Euh, un cœur vraiment ouvert parce que c'est un homme très engagé et dans le, fait de donner le savoir, donc euh, il fait partie donc des meilleurs. Donc M. Salva essaie de vous présenter en premier lieu l'histoire. Et il a organisé euh, les cours en différentes séquences de minutes que vous pouvez reconnaître au niveau du tableau. Donc dans la première partie, il va revenir sur les relations est ce que vous appelez la guerre froide. Il va faire ça en 30 minutes pour revenir sur l'historique hmm, de la guerre froide, les relations est les manifestations et les différentes conséquences. Ensuite, il va passer euh, à la Chine, la Chine de 1945 aux années 80, aux années 90, qui va s'étudier en deux étapes. La Chine euh, durant euh, la Chine sous Mao et la Chine après 1976, donc après le décès de, de Mao. Ensuite, il va passer en troisième étape sur les décolonisations qui constitue donc un socle du programme, donc un socle vraiment, un élément important du programme. Et on ne peut pas parler de décolonisation sans parler des causes. Hmm? Donc il parlera donc des causes générales à travers les causes internes et les causes ex externes. Il va également finir cette partie en vous euh, donnant quelques illustrations à travers quelques, quelques exemples de la décolonisation et ces exemples donc, vont être caractérisés en fonction de leur forme, hein, la forme violente et la forme pacifique. Et bien sûr, euh, il va terminer euh, cette partie en vous euh, faisant, en donnant l'exemple de l'Inde, du Sénégal, de l'Algérie et de la Palestine Donc, qui sont les exemples qu'il va vous proposer. En quatrième lieu, il va vous revenir un peu sur la méthodologie, parce que c'est l'élément, moi je lui dis tout à l'heure que même c'est l'élément le plus important. Parce que comme on dit, que vous apprenez vos leçons, c'est bien, vous maîtrisez les cours, c'est bien, mais quand même la méthodologie, donc c'est ce qui vous permet donc de traduire cette connaissance-là en pratique, en compétence qui sera évaluée. Donc, il va revenir sur la méthodologie de la dissertation, ensuite sur la méthodologie donc, des commentaires ISO historique. Et dans ce cas précis, je voudrais que si vous, vous avez des questions sur ça, hein, vous avez des choses qui n'étaient pas du tout claires en classe, il faut y revenir. Il ne faut pas avoir donc, de complexe pour revenir sur euh, certaines choses qui n'étaient pas du tout comprises en, classe. Et cela va finir la partie histoire. Ensuite, en deuxième phase, M. Sall va vous euh, faire quelques présentations en géo, en géographie. Et ce sera en une heure de temps. Hein. Donc, en géographie, il va revenir donc sur euh, euh, quelques résumés donc des différents cours à travers les différents espaces, hein, systèmes euh, le système monde, les espaces qui composent le système monde. Ensuite, il va revenir sur chaque espace, chaque espace étudié en fonction donc de sa physionomie hein, naturelle, du modèle de, de développement. Et quand on parle de modèle de développement, il faut savoir pour chaque modèle donc les fondements, revenir sur les manifestations et enfin donc euh, sur les limites, parce qu'il n'y a pas de modèle parfait. Chaque modèle a, des, limites. Il va revenir donc sur ces différents points avant de revenir encore sur la méthodologie de la géo, de la géographie spécialement, en parlant des calculs statistiques hein, qui, fait, qui pose beaucoup de problèmes aux élèves. Hmm? les calculs statistiques, euh, les graphiques et tout ça. Donc il va prendre le temps d'y revenir. Donc en gros, c'est ça qu'il va vous présenter pour ne pas trop monopoliser la parole parce qu'il veut faire ça en 2h30. Vous, vous devez être un peu vigilant, vigilant et, prendre, note. Et après, s'il termine, on va recevoir donc des questions de votre part pour euh, certainement euh, des réponses. Euh, je vous remercie et je donne la parole, donc, euh, sans tarder, à M. Modou, Moursal. Salut, vous avez la parole. Voilà, merci, M. Gay. Euh, je commencerai d'abord par remercier l'initiateur de ces séances d'exposé, de, synthèse en philosophie, mais aussi en histoire-géographie, notamment M. Amadouka, mais aussi le parrain, M. Ousmane Sissé. Donc je crois que ce matin, on l'a dit, nous avons déjà achevé le programme. Donc ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est tout simplement une révision. Dites-vous que donc il n'y a rien de nouveau que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous l'aviez déjà vu. Mais actuellement, vous êtes en période de révision. Donc, réviser, c'est tout simplement essayer donc d'assimiler davantage ce qui a été déjà, les connaissances qui ont été, qui ont été déjà acquises pendant l'année. Euh, je remercie aussi euh, M. Gay euh, pour sa présence. Donc, nous avons eu à cheminer pendant longtemps dans le mouvement étudiant, mais aussi à Kébémer. Donc je, le remercie donc pour ce déplacement. Voilà, donc comme il a dit, euh, vous avez euh, le chronogramme. Nous allons essayer d'abord tout simplement d'exposer une partie histoire et ensuite une partie géographie. Euh, il y a certaines leçons qui ont été omises, plus ou moins, comme par exemple la première leçon qui porte sur les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est une synthèse. Parce que ça, c'est un programme qui doit être déroulé pendant une année, neuf mois. Donc, si vraiment on veut faire la synthèse en deux heures de temps, voyez ce que cela fait. Donc, forcément, il y aura des parties qui ne seront pas omises. Mais notre objectif, notre souhait, c'est d'insister beaucoup plus sur certaines parties peut-être qui ont posé problème de compréhension. Parce qu'il y a des parties déjà que vous avez, déjà vues en début d'année et que peut-être qui ont été déjà assimilées plus ou moins. C'est l'exemple de la première leçon. Mais il y a des parties, comme par exemple les dernières leçons, certains l'ont reçu sous forme de polycopier, avec le temps aussi qui presse, d'autres ne sont pas parvenus à traiter cela de façon euh, comme il le voulait, parce que le temps pressait aussi avec les fêtes, les perturbations et tout. Donc nous allons insister sur ces, cas. Par exemple, le cas de la décolonisation au Sénégal, ou bien de la décolonisation en Algérie, ou bien sur la question palestinienne. Donc ça, c'est des questions, des leçons sur lesquelles qui posent problème. Voilà. Donc voilà le, chronogramme. Donc euh, nous allons commencer par... Maintenant, euh, l'exposé, on va utiliser le tableau pour mettre certaines notes et vous permettre aussi peut-être de prendre note, même si vous l'avez déjà dans vos cahiers. Mais c'est pour avoir donc un repère sur la progression. Voilà, donc euh, le programme d'histoire est structuré donc en deux grandes parties. La première partie, c'est le monde de 1945 aux années 1990. La deuxième partie du programme porte sur les civilisations. Donc pratiquement toutes les leçons que nous avons exposées ici sont des leçons de la première partie du programme. La deuxième partie sur les civilisations. Vous avez vu donc avec le programme réaménagé que certaines leçons, que certaines leçons ont été élaguées. Et euh, ça facilite aussi la tâche parce que au lieu de se retrouver avec 19 leçons, vous vous êtes retrouvé avec pas moins de 10 ou 15 leçons. Donc on a vraiment réduit le programme. Voilà, donc euh, pour la première partie, nous allons démarrer par les relations Est-Ouest. Mais avant cela, la première leçon a porté sur les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Et dans cette leçon, qu'est-ce que nous avons vu Nous avons vu que de 1939 à 1945, le monde a connu une guerre, la Deuxième Guerre mondiale. La première s'était déroulée entre 1914 et 1918, donc la Deuxième Guerre mondiale opposant deux camps ce qu'on appelle les puissances de l'Axe et les alliés. Et cette guerre aussi, vous avez vu que ça s'est terminé par la victoire des, alliés sur les puissances de l'Axe. Et qu'est-ce qui est à retenir Ce sont les conséquences. Et dans ces conséquences, nous les, nous les avons appréciées en plusieurs points, à savoir donc le bilan de la guerre, ensuite les règlements du conflit. Pour le bilan de la guerre, vous avez étudié donc le bilan humain, c'est-à-dire les pertes en vies humaines que la guerre a occasionnées, le bilan économique, c'est-à-dire les destructions matérielles, mais aussi les pertes financières. On sait que donc la guerre occasionne beaucoup de pertes financières, surtout pour le continent européen, qui était sorti très endetté. Nous avons vu aussi le bilan moral, pour dire que cette guerre donc, a engendré un traumatisme, une peur pour toute l'humanité. Nous avons vu aussi les conséquences politiques, parce qu'il faut, il faut considérer ces conséquences sous ces quatre angles. Le bilan humain de la guerre, les conséquences économiques en termes de pertes matérielle et financière, le bilan moral et le bilan au niveau des conséquences politiques. Ce sont surtout les conséquences politiques qui vont déterminer la suite des relations internationales. Parce que dans ces conséquences politiques, il faut retenir simplement que, au de la guerre, l'Europe a été complètement détruite, ruinée et affaiblie. Parce qu'avant la guerre, c'était l'Europe, le continent rayonnant, le continent dominant. Mais au sort de la guerre, l'Europe s'est retrouvée complètement à genoux, au profit deux, nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. E, et d'ailleurs, dans les règlements du conflit, ce sont ces deux puissances qui vont diriger les règlements du conflit à travers plusieurs rencontres. C'est la conférence de Yalta en février 1945, c'est la conférence de Potsdam en juillet-août 1945, c'est aussi la conférence de San Francisco en juin qui a été à l'origine de la naissance de l'ONU. Toutes ces rencontres ont été organisées par les Alliés pour régler le conflit, pour prendre des décisions et éviter qu'une autre guerre ne se reproduise. Donc je crois qu'en gros, et mais aussi, ces rencontres visaient donc à sanctionner aussi l'Allemagne, les sanctions infligées à l'Allemagne. C'était l'objet de ces différentes rencontres. À la suite de ces rencontres maintenant, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qu'on a constaté Qu'est-ce qu'on a constaté C'est que euh, une rivalité naissante a démarré, surtout entre les États-Unis et l'URSS, qui étaient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les deux nouvelles superpuissances mondiales. Cette rivalité a débuté tout simplement parce que ces deux puissances, qui du point de vue idéologique, sont antagonistes. L'URSS est communiste, les États-Unis sont capitalistes. Et ce sont deux idéologies contradictoires depuis la révolution industrielle. À la fin de la guerre maintenant, les États-Unis se sont portés comme étant le pays défenseur de l'idéologie capitaliste et qui avait pour but de répandre ce capitalisme à travers le monde. L'URSS aussi, c'était le principal défenseur de l'idéologie communiste. Et nous avons vu aussi euh, la différence qui existe entre ces deux idéologies. On peut dire que le capitalisme, c'est l'idéologie des riches, c'est l'idéologie qui prône ou bien qui favorise les bourgeois, alors que le communisme était venu donc pour régler donc ce euh, cette discrimination, ou bien on peut dire euh, cette inégalité. C'est pourquoi donc le communisme a été théorisé pour parvenir à une société égalitaire. Donc ces deux idéologies complètement contradictoires et les États-Unis se portent comme étant garant défenseur de l'idéologie capitaliste, l'URSS, l'idéologie communiste. Ils se sont alliés, ces deux, ces deux puissances, elles sont alliées donc pendant la Seconde Guerre mondiale pour vaincre l'Allemagne. Mais à la fin de la guerre, cette alliance sera rompue. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les relations Est-Ouest, on vous parle de rupture. Rupture pourquoi Parce qu'ils étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que l'Europe s'est retrouvée affaiblie au profit de deux nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Euh, maintenant, la deuxième leçon portera donc sur les relations Est-Ouest. Les relations Est-Ouest, donc l'Est, pour parler de l'URSS, et de ses alliés, l'Ouest pour parler des États-Unis et de ses alliés. Donc désormais, le monde est devenu bipolaire, avec deux pôles qui se dégagent. Un pôle favorable aux États-Unis, qui incarne donc le capitalisme, un pôle favorable à l'URSS, qui incarne donc le communisme. Donc désormais, le monde va se cheminer dans une autre guerre, mais cette fois-ci une guerre froide. Une guerre froide. Une guerre froide, pourquoi parce que ce n'est pas une guerre où il y a un affrontement direct entre les deux puissances, mais tout simplement un affrontement par alliés interposés. Quelles sont les causes de cette guerre Ou bien quelle est l'origine L'origine de cette guerre froide. L'origine, vous l'avez vu, euh, lors de la, des règlements du conflit, déjà, les mésententes entre les États-Unis et l'URSS avaient déjà débuté. C'est pourquoi tout juste après la guerre, euh, l'URSS avec Staline a commencé à installer progressivement des gouvernements communistes en Europe de l'Est. Les États-Unis maintenant redoutent que cette avancée du communisme puisse donc envahir toute l'Europe. Et c'est ainsi qu'ils vont réagir pour instaurer ce qu'on appelle la doctrine Truman, puis le plan Marshall. Donc, tous ces événements sont passés donc en l'année 1940-1947. Mais avant 1947 déjà, en 1946, il y a un discours donc célèbre prononcé par Winston Churchill qui parlait donc de le rideau de fer. Pour dire quoi Pour dire que l'Europe est désormais divisée en deux. Une partie ouest sous la tutelle des États-Unis et une partie est sous la tutelle de l'URSS. E, 1947 arrive, donc la mésentente devient de plus en plus intense. Et qu'est-ce qui se passe le 12 mars 1947. Le 12 mars 1947, c'est quoi La doctrine Truman. La doctrine Truman. C'est quoi la doctrine Truman C'est quoi la doctrine Truman La doctrine Truman, c'est quoi C'est une annonce du président américain Harry Truman pour dire que il est temps de stopper l'avancée du communisme en Europe. Et pour stopper cette avancée du communisme en Europe, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il a proposé Une aide, une aide à travers donc le plan, le plan Marshall. En juin 1947, en juin 1947, les États-Unis lancent ce qu'on appelle le plan Marshall. Quel était l'objectif de ce plan Marshall C'était pour financer donc les pays européens ruinés par la par la guerre. Voilà. Et certains pays l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Et ceci a accentué donc la division de l'Europe. C'est pourquoi on considère que la doctrine Truman et le plan Marshall ont été donc les pas posés par les États-Unis et qui ont abouti à la rupture entre les États-Unis et l'URSS. Mais l'URSS va réagir, va réagir en septembre 1947. Son bras droit, Juranov, le bras droit de Staline, le bras droit de Staline Andrei Zhdanov va, taxer les États-Unis d'être des impérialistes, va leur dire que vous voulez dominer le monde, vous voulez dominer l'Europe. Les États-Unis, donc, sont la puissance impérialiste. L'URSS est anti-impérialiste. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, octobre 1947 Octobre 1947, c'est quel événement C'est la création du Commune La création du Commune Le Commune c'est quoi le bureau d'information des partis communistes, avec pour objectif principalement de coordonner l'action de tous les partis communistes en Europe. Maintenant, tous ces événements marquent donc la, rupture entre les États-Unis et l'URSS. Donc on a quitté la Seconde Guerre mondiale, la méfiance s'est installée, la rupture est intervenue en 1947 avec ces événements que nous avons tout à l'heure cités. Euh, quels sont les acteurs Quels sont les acteurs de cette période quels sont les acteurs de cette période de la rupture Nous avons Joseph Staline, du côté de l'URSS, le président de l'URSS, ou bien le dirigeant de l'URSS. Nous avons Harry Truman, du côté des États-Unis. Nous avons, nous avons Winston Churchill qui a parlé donc de Rio de fer. Nous avons aussi, nous avons aussi, vous avez oublié, George Marshall. George Marshall, c'est lui qui a prononcé le discours, le discours, parce que c'est un discours pour dire que les Américains sont désormais prêts à aider les pays qui sont sortis ruinés par la guerre. Avec une proposition d'aide de, de combien 13 milliards de dollars. Ok, nous avons aussi André Judanov. André l'auteur, l'auteur de la doctrine Jiranov. Donc voilà les principaux acteurs, aussi bien du côté américain que du côté russe. Pourquoi on parle des acteurs Parce que le plus souvent, à l'examen, les, les, textes ou bien les sujets qu'on vous donne font allusion toujours à l'influence de ces acteurs sur les, sur les événements. Donc si vous avez des textes qui portent sur ces, sur euh, sur ces auteurs, sur ces acteurs, il faut savoir que vous êtes donc dans le cadre du début de la guerre, de la guerre froide. Voilà donc en quelque sorte le premier point concernant le début, le début de la guerre froide. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Après la rupture, la confrontation donc a débuté. La confrontation a débuté par des crises. Quelles sont les différentes crises que, nous pouvons noter Voilà, nous avons, nous avons principalement trois crises, trois grandes crises que vous étudiez donc en classe. Ces trois grandes crises, c'est le blocus de Berlin. En quelle année 48, 49. Voilà, donc 48, 1949. Ensuite, quelle autre crise La guerre de Corée. La guerre de Corée. 1950, 1953. Ensuite, ensuite, le printemps de Prague, oui, en 48. Ensuite, la crise de Cuba. Voilà. Ce sont les trois grandes crises euh, qui sont inscrites donc dans le programme. Mais comme vous le savez, il y a d'autres crises. Même la reprise de la guerre civile en Chine est une crise de la guerre froide, parce que cela opposait des communistes Soutenu par l'URSS et, les nationalistes soutenus par les États, par les États-Unis. Ok, le blocus de Berlin, c'est quoi Le blocus de Berlin, qu'est-ce qu'il a causé d'abord Vous savez, l'Allemagne a occupé donc une place importante dans les relations Est-Ouest parce que c'était le centre de l'Europe. C'est là où les puissances qui ont libéré l'Europe du côté de l'Ouest et celles qui ont libéré l'Europe du côté de l'Est se sont rencontrées. Et d'ailleurs, c'était le pays qui était à l'origine de la guerre. Et c'est le pays aussi qui a reçu donc des sanctions par une division en quatre zones d'occupation. Maintenant, à l'issue de cette division, nous avions quatre puissances, les États-Unis, l'Angleterre, euh, la France et l'URSS. L'URSS, donc, on peut dire que c'est le seul pays qui incarne l'idéologie communiste. Mais sinon, les États-Unis, l'URSS, les États-Unis, l'Angleterre et la France sont du côté du bloc de l'Ouest. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 1948, en 1948, ces trois pays, États-Unis, Angleterre, France, ont unifié leur zone d'occupation. Elles ont créé ces puissances une monnaie dans cette zone qu'on appelle le Deutschmark. Et ils ont laissé l'URSS avec, avec donc son secteur. Staline s'est fâché donc par rapport à cette décision et qu'est-ce qu'il a fait Il a bloqué toutes les routes qui devaient mener vers Berlin parce que Berlin aussi était une ville à l'intérieur du camp de l'URSS, du côté de l'URSS, et qui était aussi divisé en quatre zones d'occupation. Donc, les États-Unis vont organiser un pont aérien pour ravitailler les habitants de Berlin-Ouest pendant 11 mois. Et finalement, la crise se termine en mai 1949. Se termine par la division de l'Allemagne en deux. Et nous avons la RDA à l'ouest et la RFA et la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Nous avons désormais deux pays encore qui s'opposent, la RDA communiste, la RFA capitaliste. Donc désormais, l'Allemagne symbolise la guerre froide. C'est pourquoi d'ailleurs l'Allemagne a occupé un âge très important au niveau de la guerre, guerre froide avec cette première crise de Berlin, dont la conséquence la plus déterminante, c'est la division de l'Allemagne en deux, RFA et RDA. Pour ces crises aussi, j'ai l'habitude de le dire, pour chaque crise, il faut comprendre quelles sont les causes, comment elle s'est manifestée et quelles sont les conséquences. Parce que c'est ça qui vous permet donc de cerner les contours et quels sont les acteurs aussi à travers cette crise. Par exemple, dans cette crise, les acteurs, ont peut citer, parce qu'à l'époque, c'était Harry Truman, le président des États-Unis, c'était Staline, le dirigeant de l'USS. Nous avons aussi Konrad Adenauer, qui sera donc le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. OK. Euh, ensuite, la guerre de Corée. La guerre de Corée de 1950 à 1953, cette guerre aussi est intervenue dans un contexte assez particulier, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte de la crise de Berlin est différent du contexte de la guerre de Corée, qui est très différent du contexte de la crise de Cuba. Le contexte, c'est quoi Le contexte, c'est tout simplement le moment où la crise est survenue. Pour, la, pour le blocus de Berlin, c'est survenu juste après la rupture. Donc, c'était le premier champ d'affrontement. Donc, il fallait que cela soit dur. Donc, on peut dire que c'est le premier round. Dans un combat, le premier round est toujours... bras de fer entre les États-Unis et l'URSS. Ce bras de fer a abouti à la division de l'Allemagne. Ce bras de fer donc a montré la bipolarisation du monde. On peut dire que le symbole de la bipolarisation du monde, c'est à partir de, du blocus de Berlin. Euh, l'enjeu maintenant de la guerre de Corée, c'était quoi Parce que euh, tout juste après le blocus de Berlin, l'URSS aussi a voulu répandre le communisme en Asie. Et L'URSS a commencé par la Chine. La Chine est devenue communiste en 1949. En 1950, la Corée du Nord communiste attaque la Corée du Sud pour l'envahir. Donc les Israéliens ont dit, ont dit aussi que autant on fait la politique d'endiguement en Europe, autant aussi on doit faire la politique d'endiguement en Asie. Il faut arrêter donc cette avancée du communisme en Asie. En quoi faisant En intervenant militairement. C'est pourquoi donc la Corée du Sud a été aidée par les États-Unis pour se débarrasser donc de la Corée du, de la Corée du Nord, avec l'intervention aussi de l'ONU. Donc on peut dire que cette conséquence, la guerre de Corée aussi, la principale conséquence, c'est que les Américains sont parvenus à stopper l'avancée du communisme en Asie. Euh, la crise de Cuba. La crise de Cuba aussi, c'est un contexte assez, assez particulier. Nous l'avons l'habitude donc de le citer dans les conséquences, dans les luttes de la coïncidence pacifique, parce que c'était dans la période où vraiment la tension avait, avait baissé dans la coexistence pacifique. C'est pourquoi donc on y reviendra dans la deuxième partie, à savoir la coexistence pacifique. Ok, donc 1948 jusqu'à 1953, c'est la période des crises. Blocus de Berlin et guerre de Corée. Maintenant, à partir de 1953, on entame une nouvelle période, c'est la coexistence pacifique. La cohésion pacifique, c'est entre 1953 et 1962. C'est une période de baisse de tension où vraiment les crises ont diminué, où beaucoup de crises ont été résolues, notamment la guerre de Corée, la guerre d'Indochine. Toutes ces crises ont été résolues. les premières rencontres entre Khrushchev et Eisenhower entre un président américain et un président russe ont eu lieu en 1959. Une rencontre entre Kennedy et euh, Khrushchev à Vienne en 1961. Donc cela veut dire qu'on était dans une période vraiment où la tension a baissé, c'est pourquoi on l'appelle coexistence pacifique. Qu'est-ce qui l'a causé En 1953, Staline est mort du côté des États-Unis et du côté de l'URSS du moins, et Truman a cédé le pouvoir à un autre qui est Eisenhower du côté euh, des États-Unis. Ce qui fait que on a en 1953 deux nouveaux hommes politiques qui sont favorables à la détente, à la baisse de la tension. Et en plus, 1953 aussi, c'est l'année à laquelle les deux puissances étaient équilibrées sur le match, en matière d'armement, avec chacun qui détenait aussi bien la bombe H que la bombe A. Donc chacun redoutait l'autre. Ok, donc ça, ça les causes. Les manifestations, comme j'ai dit tout à l'heure, sont les les conflits qui ont été résolus, notamment la guerre de Corée, mais aussi la guerre d'Indochine, et ensuite les rencontres entre Khrushchev et Eisenhower, et, la rencontre entre Khrushchev et Kennedy à Vienne en 1961. Là sont les manifestations de la coexistence pacifique. Mais la coexistence pacifique aussi a des limites. Cela veut dire que nous sommes en période de coexistence pacifique, mais malgré cela, il y a des crises. Quelles sont ces crises qui sont déroulées dans la coexistence pacifique C'est la, deuxième crise de, Berlin, c'est-à-dire la construction du mur de Berlin en 1961, construction du mur de Berlin en 1961. Il ne faut pas confondre aussi ces deux crises. La construction du mur de Berlin en 1961 et la première crise, à savoir le blocus de Berlin en 1948-49. Donc ces deux crises différentes. OK. La crise de Cuba aussi en 1962 crise de Cuba en 1962. Euh, la construction du mur de Berlin aussi, pourquoi Parce que Berlin étant divisé en deux, Berlin-Est et Berlin-Ouest, les Berlinois de l'Ouest de l'Est passaient à l'Ouest, ce qui a fait réagir les autorités de la RDA et qui ont construit un mur à l'intérieur de la ville pour empêcher donc cette émigration de l'Est vers l'Ouest. Et qu'est-ce que cela démontre Cela démontre euh, l'inefficacité, je peux dire, ou bien le rejet même du modèle communiste par les populations. Parce que c'est un modèle qui, qui, qui, euh, qui n'est pas donc, démocratique, c'est un modèle donc, qui ne favorise pas l'épanouissement, qui ne favorise pas la liberté. Et c'est pourquoi, durant toute la période de la guerre froide, les populations de l'Europe de l'Est faisaient tout pour passer à l'Ouest. Et ça fait partie d'ailleurs des causes même de la dislocation du, du bloc commun, communiste. Ok, en 1961, en 1961, donc, les autorités de la RDA construisent un mur pour diviser la ville en deux. La crise de Cuba maintenant, c'est quoi Et quels sont les acteurs Les acteurs de cette crise de Cuba, c'était Khrushchev du côté de l'URSS et Kennedy du côté des États des États-Unis. Euh, à Cuba, en 1959, en 1959, Fidel Castro a pris le pouvoir. Fidel Castro a pris le pouvoir et a fait de Cuba un pays communiste qui était donc proche des États-Unis, ce que les Américains ne pouvaient pas admettre. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1962 Khrushchev a installé donc des fusées donc près du territoire américain pour qui, une fois lancées, pouvaient atteindre donc certaines villes américaines. Et c'est ça qui a fait réagir le président américain qui a demandé immédiatement à ce que les fusées soient démantelées. Maintenant, pourquoi cette crise est importante pourquoi cette crise est importante Parce que c'est l'une des crises les plus dangereuses, les plus graves, parce que le monde a failli sombrer dans une guerre nucléaire. C'est pourquoi c'est une crise qui est déterminante et qu'on peut considérer comme étant l'une des causes de la détente. L'une des causes de la détente. Au sortir de cette crise, les deux puissances vont se dire que nous allons désormais, nous sommes conscients du danger que représente l'arme nucléaire. Et si toutefois une guerre se produit entre les États-Unis et l'URSS, ce sera donc la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire tout pour réduire les armements, pour diminuer, pour, signer des accords. C'est ça ce qu'on appelle donc la détente. Et cette détente a eu lieu, donc la coexistence passée entre 53 et 62. On enchaîne directement avec la détente. La détente, la détente, on peut situer la détente entre entre 62 et 1975. 1962-1975. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de la détente Plusieurs accords signés, mais aussi des rencontres entre les présidents. Donc, la principale cause, c'est la crise de Cuba. 1963, le téléphone rouge est installé entre les États-Unis entre le président américain et le président russe. 1963. On peut citer aussi comme autre 1968 la signature des accords de non-prolifération des armes nucléaires. Signature des accords de non-prolifération des armes nucléaires. OK Là aussi, c'est une manifestation de la détente. Nous avons aussi des rencontres entre les présidents, les présidents américains Richard Nixon et Leonid Brejnev. Rencontre entre Nixon et Brejnev. Ce sont les deux présidents, on peut dire que j'ai l'habitude de dire que ce sont les présidents de la détente, Nixon et Brejnev. Ils se sont rencontrés donc à plusieurs reprises en 1972, 1973 et 1974. Donc là, ce sont les manifestations de la détente. Mais malgré cette détente aussi, malgré cette baisse de tension, malgré ces accords signés aussi, les conflits continuaient. Comme par exemple la guerre du Kippour qui, a eu lieu dans cette période en 1973. On peut citer aussi la guerre du Vietnam qui a continué et qui a pris fin avec les accords de Paris en 1973. Donc, euh, les deux puissances s'acheminent dans la détente jusqu'à la signature des accords d'Helsinki en 1975. Mais après la détente, la tension va reprendre dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle la reprise de la guerre froide ou guerre fraîche. Voilà. Maintenant, comme je le dis, ce sont les parties vraiment qui posent problème. La reprise de la guerre froide ou guerre fraîche. Est-ce que vous pouvez citer des événements qui des événements qui marquent cette reprise de la guerre froide ou guerre fraîche. Reprise de la guerre froide ou guerre fraîche ou guerre fraîche. Donc c'est de 1975 jusqu'à 1985 c'est une nouvelle période de tension entre les, deux puissances. Nouvelle période de tension. Parce que les États-Unis étaient dans des difficultés et le communisme commençait à progresser dans le monde. Et partout dans le monde aussi, l'affrontement Est-Ouest a débuté, contrairement à la période précédente qui est la détente. C'est pourquoi on l'appelle reprise de la guerre froide ou guerre fraîche. Et on peut citer en 1979 les soviétiques, l'armée soviétique donc envahi l'Afghanistan. Les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Pourquoi Pourquoi Pourquoi l'armée soviétique a envahi l'Afghanistan Parce que l'Afghanistan avait désormais donc avait déjà un gouvernement communiste installé en 1978. Mais ce gouvernement communiste était menacé par donc les, ce qu'on appelle euh, eh, les, les les, euh, partisans de, Ben Laden, comment on les appelle encore Les Moudjahidines, voilà, les Moudjahidines, euh, qui menaçaient donc ce régime soviétique. Et pour sauver ce régime soviétique, ce régime donc pro-communiste, les soviétiques sont intervenus. Parce que, et les Américains aussi soutenaient, soutenaient donc ces partisans euh, c'est ces partisans, ces Moudjahidou qui, qui, euh, voulaient renverser le pouvoir et mettre en place un régime commun, un régime capitaliste. Et parmi ces, euh, dirigeants, il y avait un certain Osama Bin Laden. C'est à cette époque que les Américains avaient soutenu Osama Bin Laden pour lutter contre le régime communiste qui était en Afghanistan. Donc c'est en 2001 maintenant que Osama Ben Laden s'est retourné contre les Américains. Mais ce sont les Américains qui l'avaient aidé du temps de la guerre froide pour lutter contre les contre les Soviétiques. Donc c'est ça qui a motivé l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan. On peut citer aussi en 1983 la crise des euromissiles. La crise des euromissiles. Les soviétiques avaient installé des missiles SS-20 en Europe de l'Est, des missiles qui pouvaient atteindre donc l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis aussi avaient installé des missiles en Europe de l'Ouest qui pouvaient atteindre l'Europe de l'Est. Ce qui veut dire que chaque camp avait présenté donc des missiles qui pouvaient atteindre l'autre. Là aussi, c'est une période de, c'est une période de tension. En 1980, en 1980, les Américains ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou. Les Américains boycott les Jeux olympiques de Moscou. Les Jeux olympiques de Moscou. Là aussi, c'est un symbole pour montrer leur désaccord par rapport à l'attaque des soviétiques en, Afghanistan. Et donc, ces événements, on peut dire que marquent en plus des tensions en Amérique latine, mais aussi en Asie, en Afrique du moins. Et c'est pourquoi cette période de 75 à 85, on l'appelle la reprise de la guerre froide ou guerre fraîche. La dernière période maintenant de la guerre froide concerne l'année ou bien la période 1985-1991. Ok, ici aussi, généralement, c'est des périodes qui ne sont pas tellement bien comprises. Donc la fin de la guerre froide. Fin de la guerre froide. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici Qu'est-ce qu'il faut retenir ici Entre 1985 et 1991, qu'est-ce qu'il faut retenir Quelles sont les causes de la dislocation du bloc communiste Quelles sont les causes de la dislocation du bloc communiste Est-ce que vous pouvez répondre à cette question C'est quoi Qu'est-ce qui a été à l'origine de la dislocation du bloc communiste Hein Le L'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Ok, ça fait partie. Les événements de la fin de la guerre froide. Là aussi, c'est important. Les événements de la fin de la guerre froide. OK. Parmi les causes de la dislocation du bloc communiste, on peut dire d'abord le rejet de ces populations. Les populations qui ne voulaient plus du système communiste. Les populations qui avaient marre de ce système, qui les oppressait, qui ne les permettait pas d'être libres parce que le bloc de l'Ouest aussi, c'est pourquoi d'ailleurs le bloc de l'Ouest, on l'appelle le monde libre, parce qu'il considère que c'est là la liberté, c'est là la démocratie. Et durant toute la période de la guerre froide, ces populations de l'Est ont fait tout pour passer à l'Ouest. Et on, a, est allé jusqu'à construire un mur pour les empêcher. Donc, tous les pays, les populations revendiquaient, revendiquaient la liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant En 1985, Mikhail Gorbachev est venu au pouvoir et il a annoncé des réformes, notamment la perestroïka et la glasnost. La glasnost, c'est quoi La glasnost, c'est euh, l'absence de censure, la liberté, liberté d'expression. C'est-à-dire, euh, on va mettre plus de liberté, on ne va plus opprimer les populations, on va laisser les populations s'exprimer librement. La perestroïka, c'est quoi On va restructurer l'économie. Mais c'est surtout le second point, c'est-à-dire la glasnost, qui va, qui va causer la dislocation. Parce que les populations de l'Europe de l'Est vont profiter de cette, de cette nouvelle orientation pour se soulever, pour manifester et pour sortir progressivement du communisme. Donc la première cause de la dislocation, c'est le rejet des populations, mais aussi les manifestations qui ont été occasionnées par la glasnost euh, qui a été prônée par Gorbatchev. Deuxième, euh, cause de, la dislocation donc, du, bloc commun, du bloc communiste, c'est que l'URSS, qui était une fédération, donc 15 républiques fédérées, a fini donc par éclater. Chaque pays a pris son, son indépendance. Et ils ont créé une nouvelle entité qu'on appelle la communauté des États indépendants. Ce qui fait que Gorbatchev a fini donc par démissionner. Donc il y a deux étapes. Une partie où les populations ont rejeté le communisme et sont sortis progressivement, c'est-à-dire les populations de l'Est, et une partie où c'est le bloc, l'URSS même, qui a fini par éclater et que chaque pays a pris son indépendance. En 1991, donc, Gorbatchev démissionne. Et ce qui marque la fin de la guerre froide, la fin du communisme. Euh, les, événements de la fin de la guerre forte maintenant, il ne faut pas oublier euh, la chute du mur de Berlin en 1989, la réunification des deux Allemagnes en 1990, la démission de Gorbatchev en 1991 et même la dissolution donc du pacte de Varsovie en 1991. Tout ça sont des événements qui marquent en fait la fin de la guerre, de la guerre froide. Nous avions deux camps, le, premier donc a disparu, donc la guerre froide s'achemine, la guerre donc se termine sur euh, sur, ces deux, sur ces différents événements qui ont eu lieu dans les années 80, 90. Donc voilà en résumé ce qu'on pouvait dire par rapport à la guerre froide. Maintenant, faire un glissement un peu sur la méthodologie. Donc, grave, grave. Non, non. un peu. je vais résumer avant que tu passes à la deuxième partie. Hmm. Voilà. Donc, je disais euh, faire un petit glissement sur la méthodologie. Le glissement, c'est quoi C'est que généralement, vous avez, vous avez des documents qui portent sur la guerre froide mais ces documents sont relatifs toujours à une certaine période, soit sont relatifs à une certaine période, soit au début de la guerre froide, soit dans la coexistence pacifique, soit dans la détente, soit dans la reprise de la guerre froide ou bien dans la fin de la guerre, de la guerre froide. Donc, euh, après avoir lu le texte, c'est à vous de savoir de situer le texte dans la période et de dégager le contexte historique par rapport à cette période-là. C'est pourquoi donc on vous donne, on, on, vous dit très souvent que si par exemple le texte porte sur le début de la guerre froide, il faudrait toujours dire ce texte, peut-être quand vous dégagez le contexte, peut-être situé dans le contexte, dans le contexte de la guerre froide, Vous bien dans le contexte du début, du début de la guerre froide. Ce texte peut être situé dans le contexte du rapprochement. Ce texte peut être situé dans le contexte de la fin de la guerre froide. Tout dépend de ce qu'on vous dit dans le, dans le texte. Parce que dans les questions, au niveau du commentaire, le contexte donc est très déterminant. Et généralement, si vous ne comprenez pas le contexte, vous ne pouvez pas répondre aux autres questions. Et il est très rare de voir un texte de commentaire où il n'y a pas de contexte qui est, pour, qui est posé. Donc c'est pourquoi il est très important de savoir distinguer les différentes périodes de la guerre froide, euh, le début, les crises, la coexistence pacifique, la détente, la reprise de la guerre froide et la fin de la guerre, de la guerre froide. OK. Voilà, donc euh, je donne la parole à M. Guy, il insiste là. Merci beaucoup. Ce n'est pas évident ce qu'il a fait. Donc c'est un bon boulot, c'est un travail donc harassant qu'il est en train de faire. On vous remercie, M. Sall. Donc je pense que sur le plan chronologique, vous avez bien reçu donc, le message où il est parti donc depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hmm? Il a fait va boire sal donc donc il, est parti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour vous faire donc la chrono la chronologie à travers donc les différentes étapes donc je pense que vous avez bien pris note ok ensuite il a un peu abordé ce qui est très important c'est la dernière partie là qu'il a fait sur la méthodologie moi j'aime la méthodologie parce que c'est ce qui permet pratiquement à l'élève de montrer pratiquement donc ce qu'il a appris. Hein. Donc, euh, vous soufflez avant de passer peut-être à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait On prend une pause. Hmm? Ok, donc on continue donc euh, avant la pause. Donc on va laisser M. Sall continuer pour ne pas pour qu'il ne se refroidisse pas, continuer dans la deuxième partie. Voilà, donc euh, la deuxième partie maintenant porte sur les décolonisations. Euh, les décolonisations, suivant d'abord les causes générales et les formes, ensuite les exemples. Euh, je ne vais pas trop insister sur euh, les causes générales et les formes, parce que comme, comme son nom l'indique, c'est les causes du point de vue général. Les causes internes et les causes externes. Dans les causes internes, le plus souvent, ce qu'on cite, ce sont les méfaits de la colonisation. Certains disent la colonisation elle-même. Et dans les causes internes aussi, nous avons le rôle joué par les mouvements nationalistes dans les causes externes, nous avons l'impact de la Seconde Guerre mondiale, le rôle joué par l'ONU, l'anticolonialisme des États-Unis et de l'URSS, mais aussi l'affirmation du tiers-monde à travers la conférence de Bandung. Là sont les différentes causes, aussi bien internes que externes. Les causes, c'est quoi Les causes, c'est tout ce qui a permis de faciliter le processus de décolonisation. Quand on dit décolonisation, c'est tout simplement ce processus qui a permis à ces pays anciennement colonisés d'accéder à l'indépendance. Ok, maintenant, si on prend les formes aussi, on distingue deux formes. Une forme pacifique et une forme violente. Certains pays ont accédé à l'indépendance par la voie pacifique, d'autres par la voie, par la violence. Par la voie pacifique, nous avons l'exemple de l'Inde, mais aussi nous avons l'exemple du Sénégal pour cette année. Et par la violence, nous avons l'exemple de l'Algérie. Euh, maintenant, la question palestinienne, c'est une décolonisation, mais qui a une certaine particularité par rapport aux autres. Parce que c'est une décolonisation qui a abouti donc jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, à un affrontement entre les Arabes palestiniens et l'État d'Israël. Ok, donc si on se réfère, si on se réfère à la décolonisation pacifique, l'exemple de l'Inde. Ici, qu'est-ce qu'il faut retenir S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir pour la décolonisation de l'Inde D'abord, le nationalisme. Le nationalisme le nationalisme en Inde. OK Le nationalisme en Inde a été incarné par quel parti Allez-y. Le nationalisme en Inde. Quels sont les partis politiques qui ont incarné le nationalisme en Inde le parti du Congrès, voilà, le parti du Congrès et la Ligue musulmane. La Ligue musulmane. Le parti du Congrès, vous l'avez vu, qui a été dirigé par Nehru et la Ligue musulmane Ali Jinnah. Voilà, Nehru, mais aussi Gandhi. Nehru et Gandhi. Nehru et Gandhi et la Ligue musulmane dirigée par Ali Jinnah. Voilà, Ali Jinnah. Mais ces deux partis donc étaient différents. Pourquoi Parce que le parti du Congrès était dominé par les élus et la Ligue musulmane, comme son nom l'indique, était dominée par les musulmans. C'est pourquoi ils avaient la même aspiration, c'est-à-dire la revendication de l'indépendance de l'Inde, mais le parti, la Ligue musulmane, voulait l'indépendance dans la partition, ne voulait pas avoir l'indépendance en collaboration avec euh, le parti du, du Congrès. Et ils ont atteint leur objectif parce que finalement, l'Inde a obtenu son indépendance dans la division avec la création de deux États, le Pakistan et l'Inde. Le Pakistan musulmans et l'Inde donc était dominée par les hindous. Maintenant, la particularité ici, c'est quoi C'est une décolonisation pacifique, mais qui a été émaillée de violence. C'est pourquoi aussi, dans ce type de décolonisation, il faut toujours relativiser. C'est une décolonisation pacifique, mais pas totalement, parce qu'il y a des violences du début jusqu'à la fin du, procès, du processus. Euh, L'Inde donc a obtenu son indépendance le 15 août 1900. 47, indépendance de l'Inde. Il y a des dates clés aussi qu'il faut retenir. Indépendance de l'Inde, mais dans la division. Dans la division. L'Inde et le Pakistan. Pakistan oriental et Pakistan occidental. Et vous allez voir que le Pakistan oriental va finalement donner le Bangladesh en 1971. Euh, voilà, donc ici c'est une décolonisation pacifique. Pourquoi parce que la méthode de lutte utilisée par Gandhi est une méthode non violente. Gandhi n'a pas pris les armes pour combattre les Anglais. Il a utilisé donc des méthodes comme le boycott, comme le refus de coopérer, comme la désobéissance civile. C'est pourquoi cette décolonisation est considérée comme étant pacifique du point de vue du processus. Mais l'aboutissement a été donc violent, parce qu'il y a eu des affrontements entre les musulmans et les hindous. Ok euh, Deuxième décolonisation pacifique, le cas du Sénégal. C'est bon Voilà, le Sénégal maintenant, la décolonisation du Sénégal. La décolonisation du Sénégal. Du Sénégal. Ok, maintenant, pour le Sénégal, il faut retenir essentiellement les étapes. Les étapes. Quelles sont les étapes Les étapes de la décolonisation du Sénégal. Quelles sont les étapes Voilà. De la décolonisation du Sénégal. Voilà. D'abord, la tenue de la conférence de Brazzaville conférence de Brazzaville en quelle année hmm? en 1944 ok ensuite la naissance de l'Union française en 1946 donc on va dire tout, euh, on va éclaircir pourquoi ces points influent sur la décolonisation au Sénégal ensuite la loi cadre Gaston fer il y en a que peu qui parlent la loi cadre Gaston de fer ok ensuite la loi cadre Gaston de fer c'est en quelle année 1956 ensuite quelle étape 58, qu'est-ce qui s'est passé La communauté franco-africaine. La communauté franco-africaine. Ou bien la communauté française, si vous voulez, franco-africaine, en 1958. Et quelle autre étape La Fédération du Mali, la Fédération du Mali. À la naissance de la Fédération du Mali, le Sénégal n'était pas complètement indépendant. La Fédération du Mali en 1959. Ensuite, l'indépendance en 1960. L'indépendance en 1960. Voilà les grandes dates de la décolonisation du Sénégal, c'est-à-dire les grandes étapes sur lesquelles la politique française, parce que c'est des étapes donc de la politique française. Par exemple, 1944, quand on dit la conférence de Brazzaville en 1944, la conférence de Brazzaville, elle montre la position que la France avait avant même la fin de la guerre par rapport aux colonies. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous utilisez aussi ces termes, il faut savoir pourquoi vous les utilisez. Quand on dit les Arabes de la décolonisation, vous citez la Convention de Brazzaville, il faut savoir la Convention de Brazzaville, c'est quoi Elle a été tenue par la France, notamment par le Comité France de libération nationale, pour, pour donner la position de la France par rapport donc à, à l'après-guerre. Comment la France doit gérer ses colonies. Et qu'est-ce qui a été retenu La France dit, après la guerre, il n'est pas question de donner l'indépendance. On écarte toute idée d'autonomie. Cela veut dire que la France, en 1944, n'était pas du tout disposée à donner l'indépendance à ses colonies. Mais la France était disposée à faire des réformes. C'est ça l'intérêt de la conférence de Brazzaville. Ces réformes, c'est quoi C'est de dire que Maintenant, vous n'êtes plus des colonies, mais vous êtes des départements d'outre-mer. Vous pouvez avoir des représentants à l'Assemblée nationale française. Dans la future assemblée qu'on va créer, vous pouvez avoir des représentants. Mais vous ne pouvez pas avoir l'indépendance. C'est ça l'objectif de la conférence de Brazzaville. En 1946, la France se dote d'une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, les colonies maintenant pouvaient avoir des représentants le Sénégal a été représenté par Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye. Ce sont les deux qui ont représenté le Sénégal à l'Assemblée nationale française avec la nouvelle constitution de la 4e République en 1946. Donc cela veut dire que désormais le Sénégal a un représentant à l'Assemblée nationale française. Donc c'est un, c'est un calmant, c'est un calmant, parce qu'on venait de sortir de la guerre et les colonies commençaient déjà à revendiquer l'indépendance on, le leur calme, on leur dit que maintenant vous pouvez avoir des représentants. Là aussi, c'est essentiel dans la marche vers l'indépendance. Et Lamine d'ailleurs, va introduire une loi qui supprime donc l'indigénat, c'est-à-dire qui fait que euh, cette discrimination qui existait au Sénégal, où on avait des citoyens et des sujets ou bien des indigènes, cette discrimination va cesser avec la loi Lamine en 1946. Au fait, Boigny aussi va introduire une loi, l'interdiction du travail forcé. Ce qui veut dire qu'en 1946, donc, la France avait fait des réformes, mais n'avait pas encore donné l'indépendance. Maintenant, en 1956, parce que là aussi c'est 10 ans, entre-temps beaucoup de choses sont passées. La France a subi une défaite à Dien Bien en 1954. Euh, la guerre d'Algérie a débuté en 1954, plus précisément le 1er novembre. La conférence de Bandung s'est tenue en 1955 pour demander euh, la libération des pays colonisés. Et l'Union aussi exerçait une pression sur la, sur la France. Ce qui fait que toutes ces pressions, aussi bien internes que externes, ont poussé la France à faire, voter une nouvelle loi, c'est-à-dire la loi cadre Gaston de, Gaston de Fer en 1956. Cette loi qui a été proposée le 23 juin, qui a été votée donc le 23 juin 1956, adoptée donc par l'Assemblée nationale le 23 juin 1956. Que disait cette loi Quel était l'objectif visé par cette loi Cette loi cadre Gaston de Fer. Quel était son objectif C'était de créer ce qu'on appelle des assemblées territoriales. On avait donc plusieurs colonies en Afrique de l'Ouest. La France dit maintenant, il faut que chaque colonie ait son propre gouvernement son exécutif local. Mais, mais toujours, les grandes décisions viennent de la France. Mais il faut que chaque colonie ait son exécutif local. Parce qu'auparavant, les colonies étaient regroupées dans une fédération qu'on appelle l'AOF pour l'Afrique de l'Ouest et l'AF pour l'Afrique, l'Afrique centrale. Maintenant, lorsqu'on a créé la loi 4 de Fer, parce que l'AOF et l'AF, chacune de ces entités était dirigée par un gouverneur qui dirigeait donc toutes les colonies de l'AEF, un gouverneur qui dirigeait toutes les colonies de l'AEF. Mais lorsqu'on a créé, qu'on a voté la loi cadre Gaston de Fer, chaque colonie désormais se gère elle-même. Chaque colonie devient autonome. C'est pourquoi ici, à part de là, on parle du début de l'autonomie. On peut dire que la véritable marche vers l'indépendance du Sénégal a commencé en 1950-56. C'est pourquoi d'ailleurs, cette période, généralement, on parle de, de la marche vers l'indépendance. Parce que la France était disposée à accorder l'indépendance, mais de façon progressive. Elle était obligée. Le langage que la France a tenu en 1956 est très différent du langage que la France avait tenu en 1944. Parce qu'en 1944, la France était opposée à toute idée de décolonisation. Mais en 1956, la France donc a commencé à changer parce qu'elle a accepté l'autonomie pour chaque colonie. C'est ça le sens de la loi cadre Gasson de, Gasson de Fer. Les événements évoluent. 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir en France. Cette arrivée aussi du général de Gaulle est très importante dans l'histoire de la décolonisation de l'Empire, de l'Empire français. Pourquoi Parce qu'avant de Gaulle, la France se refusait de parler d'indépendance. Mais c'est lorsque De Gaulle est venu qu'il a complètement changé le discours de la France et s'est mis dans les dispositions d'accorder l'indépendance aux colonies. C'est pourquoi, lorsqu'il est venu, il a proposé d'abord une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution devait mettre fin à la 4 République. Et c'est pourquoi, en 1958, marque la naissance de la 5 République. De Gaulle met en place une nouvelle constitution dans laquelle les colonies on ne va plus donc les appeler des colonies, mais les colonies et la France vont former donc une, communauté. Une communauté dans laquelle chacun a la liberté maintenant de prendre son indépendance. Donc vous, savez, voyez, euh, le changement est progressif. Ce qui était en 1944 est différent de ce qui est en 1956 est complètement différent de ce qui est en 1958. Parce qu'en 1958 déjà, le Sénégal pouvait accéder à l'indépendance parce qu'on lui avait donné la possibilité. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque De Gaulle est venu ici, à Dakar, le 20 août 1958, Valdio Djendjaï s'est adressé à lui dans un discours. Et d'ailleurs, pourquoi ce fait historique Parce que tous les pères de l'indépendance du Sénégal étaient absents ce jour-là. C'est Mamoudou c'est Senghor. Il ne voulait pas se mettre en face de De Gaulle et lui dire nous réclamons l'indépendance. Malgré le fait que aussi le peuple, les Sénégalais voulaient l'indépendance. C'est pourquoi d'ailleurs, il y avait une importante communauté après les porteurs de pancartes qui demandait à De Gaulle de donner l'indépendance au, Sénégal. Et De Gaulle est même allé jusqu'à le dire, je m'adresse aux porteurs de pancartes, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Mais si vous ne voulez pas, si vous ne la prenez pas, donc restons dans cette communauté franco-africaine. pour dire que De Gaulle donc était était donc euh, frustré de l'accueil qui a été réservé à Dakar. Et Valdio a pris donc la parole pour dire que nous voulons l'indépendance, mais pas la rupture. Nous réclamons l'indépendance, mais nous ne voulons pas la rupture complète. Mais la volonté d'accéder à l'indépendance est là. Et qu'est-ce qui s'est passé De Gaulle donc a laissé aux Sénégalais le choix le choix. c'est de voter le référendum, d'accepter de continuer avec la France dans la communauté ou bien de prendre leur indépendance. Donc, le discours de Valjean Ndiaye, c'est le 26 août 1958. Le référendum devait se tenir le, le 28 septembre 1958. C'est la date du référendum. Le discours a été tenu le 26 août 1958. Le 28 septembre 1958, le Sénégal a voté oui et a adhéré donc à la communauté franco-africaine. Mais euh, cette adhésion lui donnait aussi la possibilité à tout moment de sortir. C'est ça, le sens de la communauté franco-africaine on s'engage avec la France dans une communauté, mais à tout moment, nous avons la possibilité donc de, sortir. Et c'est pourquoi le Sénégal a choisi cette, voie, c'est-à-dire s'engager avec la France dans la communauté en 1958. Et dire que en 1959, plus précisément le 17 janvier 1959, le Sénégal va s'allier donc avec le Mali pour former ce qu'on appelle la Fédération du Mali. Et dans cette fédération du Mali aussi, euh, c'était comme une fédération où chacun avait la possibilité d'avoir son indépendance. Donc la fédération du Mali est créée donc, le, 17 janvier 1959. Le Sénégal, le Sénégal donc va choisir euh, de cheminer avec le Mali jusqu'en 1960. Jusqu'en 1960, où le 4 avril, le 4 avril 1960, le 4 avril 1960, la France va faire ce qu'on appelle les transferts de compétences. Parce que les transferts de compétences à la fédération. De la communauté donc à la fédération. la France donc fait les transferts de compétences le 4 avril 1960. Le 20 juin, le Sénégal proclame son indépendance et la fédération du Mali va éclater donc dans la nuit du 19 au 20 août 1960 ce qui, accorde donc le Sénégal son indépendance totale à partir de l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc voilà les grandes étapes de la décolonisation du Sénégal. Et les acteurs aussi, il ne faut pas les oublier, les acteurs de la décolonisation du Sénégal. Il faut savoir les présenter aussi, parce qu'il est inadmissible qu'à l'examen, on vous demande de présenter un Senghor, un Mamadou ou bien un Valjean et que vous soyez incapable de les présenter. C'est pourquoi à chaque fois, j'insiste sur la présentation des personnalités historiques qui ont marqué l'histoire. Surtout l'histoire du Sénégal. Surtout l'histoire du Sénégal. Vous devez être capable de présenter toutes les personnalités historiques qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Léopold Sédar Senghor, Valjo Ndiaye, Mamadou Dia, Lamine Gueye, surtout. Ces quatre personnalités, vous devez être capable de, de pouvoir les présenter de donner leur fonction et un événement dans lequel chacun s'est illustré. Parce que c'est ça qu'on vous demande. Si vous prenez par exemple Léopold Sédar Senghor, il a été député à l'Assemblée nationale française. Il a été donc le premier président du Sénégal de 1960 à 1981. Si vous prenez donc Lamine Gueye, il a été euh, le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal de 1960 à 1968. Si vous prenez donc Mamadou Dia, il a été le président du Conseil du Sénégal de 1977 à 1962. Là aussi, il faut savoir que Mamoudou et Senghor ont longtemps cheminé ensemble. Mais c'est en 1962 qu'a rupture intervenue entre les deux. Donc là aussi, c'est les événements qui entrent dans le cadre de la décolonisation. Parce que Mamoudou et Senghor, euh, même s'ils partageaient donc le même parti, après l'indépendance, ils avaient des visions, des points de vue qui étaient différents par rapport à la voie qu'il fallait prendre pour faire développer le, pays. Mamoudou Dia a été taxé d'être pro, soviétique parce faut savoir aussi que cette décolonisation s'est passée dans le cadre de la guerre froide. Mamoudou Dia a été accusé donc d'être proche du système socialiste, du système soviétique. Et on le sait très bien, à l'époque, tout, toute personnalité, tout leader qui était proche du système soviétique sera écarté ou bien éliminé tout simplement c'est le cas de Mamadou c'est le cas de Patrice Lumumba, c'est le cas de Thomas Sankara. Tous ces leaders accusés à tort ou à raison d'être pro-soviétiques ont été finalement éliminés. Voilà. Donc euh, là, c'est le différent qui a opposé Senghor à Mamadou Dia en 1962. Donc ce qu'il faut comprendre dans la décolonisation du Sénégal, en gros, c'est ça, c'est que euh, au début, la France n'était pas dans des dispositions pour donner l'indépendance. Mais c'est à partir de 1956 que la France va procéder par plusieurs réformes, notamment la loi cadre Gaston de Fer qui va instaurer plus d'autonomie, notamment la communauté franco-africaine que De Gaulle a proposée après son retour au pouvoir, la fédération du Mali où le Sénégal va s'allier avec le Mali et plus tard l'indépendance en 1960. Donc voilà pour la décolonisation du Sénégal du Sénégal. Voilà, je vous donne. Hein. Merci, M. Sall. il va prendre une petite pause pour un peu souffler et reprendre la deuxième partie. Je pense que l'essentiel du programme a été bien présenté si nous revenions un peu sur les relations Est-Ouest, je pense que vous avez bien noté la chronologie qu'il vous a présentée. En partant des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place donc des deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de, l'Ouest. Et les tensions qui ont opposé ces deux camps sous le vocable de guerre de guerre froide. il vous a montré le processus et les différentes étapes de cette guerre froide-là en partant des causes. Il a donc présenté également les différentes crises. Euh, vous voulez prendre une pause Vous, vous voulez souffler ah moi je ma wax ngeen wax de da ngeen di ma wala ah donc, euh, il, va, il, a présenté donc également les limites de la guerre, les, limites de la, de pacifique à travers euh, la crise euh, de Berlin, la deuxième crise de Berlin de 1961 et la crise des fusées de 1962. Ensuite, il, il vous a présenté la détente, qui est cette phase de rapprochement entre les deux camps au lendemain de la crise des fusées de, de Cuba. Et ce rapprochement, vous avez vu que cela a été symbolisé par les éléments qu'il vous a présentés, par exemple le téléphone rouge, donc les accords SALT, les accords de non-prolifération des armements nucléaires, nucléaires, mais également la visite réciproque des dirigeants des deux, des deux camps. Ensuite, il vous a parler de la guerre, de la guerre fraîche. Donc cette guerre fraîche qui peut désigner sous le vocable du retour de la guerre, du retour de la guerre froide. Donc il nous a montré euh, l'historique de cette guerre fraîche-là et ses différentes manifestations à travers donc, euh, le coup de Kaboul, hein, l'invention de euh, l'URSS, de l'Afghanistan par l'URSS, par l'URSS. Enfin, il a terminé en vous présentant la, présentant la fin de la guerre froide à part de 1985 avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbachev, avec ses deux politiques, la glasnost et la perestroïka. Donc, il a terminé en présentant la chute du mur de, de Berlin en 89 comme étant euh, l'élément qui symbolise euh, la fin de la guerre, de la guerre froide. Et dans la deuxième partie, la, euh, la Chine, je pense que M. Sall, vous l'avez sauté. Après, peut-être si vous voulez, donc il va intervenir sur la Chine, donc de 1945 aux années, 80, aux 90. Donc c'est un élément important. important. Peut-être il va y revenir après. Mais il a quand même entamé, on parle de la décolonie, de la décolonisation. La décolonisation ne peut pas se comprendre sans ces sans ses causes. Hmm? Sans ses causes et ses formes. Mais également à travers ses exemples. L'organisation cause l'âme, forme et exemple. Donc pour les causes, il vous a bien présenté les causes générales hmm? et les causes, euh, euh, les causes internes, je veux dire, et les causes externes. Ensuite, donc, après les causes, il vous a présenté les formes, la forme pacifique et la forme violente la forme pacifique. Donc, et euh, l'exemple du Sénégal, donc il a pris comme euh, exemple de décolonisation pacifique, et la forme violente, il a pris l'Algérie, l'Algérie également pour la forme violente, mais pour la forme pacifique, il a pris l'Inde. Et dans l'Inde, si vous avez bien compris, il a voulu un peu relativiser en vous disant que l'Inde est une décolonisation euh, sous forme certes pacifique, mais qui est jalonné par des actions violentes. Parce qu'une forme certes pacifique, mais qui aboutit à la partition donc, de la colonie en deux États, là c'est certes dans le processus, donc c'est pacifique, mais dans le résultat, donc c'est cela donc, euh, qui, s'est traduit par cette partition. il faut à chaque fois relativiser que cette forme certes pacifique a été donc jalonné par quelques éléments euh, qu'on peut retrouver dans la forme violente. Et je pense sans tarder, Moussal, euh, donc nous, allons euh, donner pour deux minutes la parole à M. Cham, pour qu'il fasse euh, bonjour tout le monde. Je salue toute l'assistance. Mes mots ne seront pas longs. Je pense que tout ce qui devrait être dit a été bien dit par les intervenants qui m'ont précédé. En l'occurrence, monsieur le professeur Sall, qui a fait vraiment bien exposé sur euh, l'histoire politique même du Sénégal et de manière générale. Avant d'aller plus loin, je voudrais adresser mes salutations les plus révérencieusement distinguées à l'endroit du directeur Sissé, qui a pris aujourd'hui une bonne initiative très appréciée par les élèves, par les parents d'élèves, par les anciens élèves, étudiants et chercheurs aujourd'hui. Monsieur Cissé, vraiment, je vous remercie. Il est un brillant cadre dans... Merci. Monsieur Ousmane Sissé, c'est un roi un brillant cadre dans, l'administration sénégalaise, qui est actuellement directeur de la Société nationale des mines. C'est un homme compétent, très discipliné, quelqu'un qui travaille et qui a gagné la confiance du président de la République et qui est en train de mener un travail extraordinaire et qui, qui participe dans le développement économique et social au niveau national. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a des engagements et qui veut vraiment votre soutien et votre appui. Parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, ça va participer également dans le renforcement du niveau des étudiants, des élèves, et qui veut également mettre toutes les chances à vos côtés. Monsieur le directeur, je vous remercie. Nous vous remercions également par rapport à l'engagement que vous avez pris pour venir à Kébémer et participer dans le développement local avec des programmes en ce qui concerne la décentralisation et gestion des collectivités territoriales. Le Sénégal, c'est un État unitaire décentralisé qui a adopté des lois décentralisatrices avant même son accession à la souveraineté internationale, avant même 1960. Après, il y a approfondissement avec l'acte 1 en 1972 avec l'acte 2 en 1996 et aujourd'hui nous parlons de l'acte 3 de la décentralisation en 2013. Aujourd'hui on parle de la territorialisation de l'action publique. On parle également des politiques publiques. Monsieur Ousmane Sissé, il a des initiatives en ce qui concerne les domaines de compétences qui sont transférés à toutes les collectivités locales, dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine sanitaire et de l'éducation aujourd'hui pour mettre en œuvre une compétence dans le domaine de l'éducation, raison pour laquelle il a organisé ce panel, cette conférence, parce que l'éducation, c'est un domaine de compétence qui est partagé entre l'État et les collectivités territoriales. Et Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Cheikh Ante disait que armez-vous de sciences jusqu'aux dents. Monsieur Ousmane Sissé également, il est en train de mettre des programmes. Comme aujourd'hui, le président de la République, il a inauguré récemment le Détresse Center, qui participe dans, le, dans la souveraineté numérique. Il y a la création de l'espace de l'ENO, l'espace numérique ici à Kébamar. Il a également joué un rôle important dans la création et dans la construction des logements sociaux. Il est en train de faire beaucoup d'efforts également dans les négociations pétrolières, dans les contrats pétroliers, dans les contrats de partage de production, dans l'exploitation de mines du Sénégal, Sabodola, Kédougou et partout. Monsieur Sissé, vraiment, je vous remercie par rapport... Je vous remercie par rapport à ça. Je voudrais également remercier les professeurs qui nous ont, qui nous ont soutenus, qui nous ont encadrés. Parce que moi, j'ai le bac ici en 2008-2009 et juste pour encourager les élèves. Vous êtes nos sœurs, vous êtes nos frères. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'amis qui sont dans l'administration, qui sont des inspecteurs des impôts, des inspecteurs des douanes, des commissaires, des commandants, des médecins. Partout, dans tout le corps, il y a des élèves qui sont issus dans euh, ce lycée. Moi-même qui vous parle, je suis enseignant dans les universités privées du Sénégal. Et j'ai été formé ici, au lycée de Kebemer. Donc, vous êtes doté de toutes les compétences donc vous êtes toutes les, donné toutes les compétences et les capacités requises pour réussir demain. Donc nous vous souhaitons également toute bonne chance et que Dieu vraiment vous assiste. Mais surtout également d'aider et d'appuyer votre père, votre frère Ousmane Sissé qui est venu avec un programme très ambitieux. Un programme qui va développer notre collectivité territoriale. Il a une il a des vraiment ambitions dans tous les neuf domaines de compétences. Après, il va partager avec vous le reste de son programme. Je vous remercie. C'est bien dit, M. Tiens, merci. Donc, euh, sans plus tarder, si vous me le permettez, chers élèves, salle va passer à la deuxième étape du programme. Et on a fait un petit réaménagement. Il devait présenter la méthodologie en histoire, à savoir la dissertation et le commentaire historique. On va réserver ça à la fin et il va attaquer directement la géo, la géographie. Et la troisième partie consistera donc à synthétiser l'ensemble du programme en histoire et en, et en géographie, à savoir donc la méthodologie de la dissertation et la méthodologie euh, du commentaire historique et du commentaire géo, géographique. Entre-temps, si vous avez des questions, il faut les noter et nous les acheminons ici pour que après la lecture sera beaucoup plus facile pour progresser plus vite. Donc les questions, il faut les écrire. Hein. Après, on va passer pour les ramasser pour donc certainement des réponses appropriées. les salles, c'est bon. élève quoi il faut me voir quoi il faut élève voir. Hmm? comment donc dans la géographie il va essayer donc euh, par la pratique de vous montrer un résumé du pro du programme le programme qui s'intitule en une leçon introductive que vous avez vue au début, à savoir le système, le système, le système, monde, les espaces inter, interdépendants. Ensuite, vous avez étudié donc ces différents espaces en commençant par l'espace nord-américain, nord dont le modèle de cet espace-là, euh, le modèle est conçu par les États, par les États-Unis d'Amérique. Après, bien sûr, il y a l'espace euro, européen. Et cette, année, vous avez étudié la France comme, comme modèle. Après donc l'espace européen, il va passer euh, en Asie-Pacifique, Asie Pacifique, où il y a là-bas deux puissances. Un pays développé euh, représenté par le, Japon le Japon et un pays MR, représenté par, par la Chine. Donc après l'Asie-Pacifique, c'est euh, l'Amérique latine, dont le modèle là-bas, c'est le, le Brésil. Après, on termine par le continent africain. Le continent africain où il va aborder donc les problèmes, hmm, les problèmes de développement du continent africain et terminer par le Sénégal, le donc qui est l'exemple étudié dans le continent africain dans le continent africain. Et après cette partie, bien sûr, il va euh, revenir sur la méthodologie de la, disserta, de la dissertation, ensuite le commentaire histo, historique, sur le commentaire géo, géographique, à travers ces deux parties, les graphiques, mais également les, les calculs. Donc, avec cette pause, prenez donc les questions sur une, sur une, sur une feuille. Après, vous les ramassez et on va après les lire pour M. pour monsieur Salle. Ça y est. Donc, votre écoute, s'il vous plaît. On reprend. Voilà, merci. Donc, euh, on va reprendre un peu la géographie. Donc vous avez, vu, on a voulu vraiment glisser sur la décolonisation en Algérie, la question palestinienne, mais ça risque de durer parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi donc nous avons décidé d'écouter un peu et de venir sur la, géographie. Euh, donc pour la géographie, c'est une étude régionale. C'est une étude régionale avec une première leçon qui est une leçon de synthèse, à savoir le système monde des espaces interdépendants. Euh, l'intérêt ou bien l'importance de cette leçon, c'est que cela permet de voir de façon globale tous les espaces à l'échelle mondiale. Parce que le programme d'histoire, le programme de géographie du MES, vous avez une étude, une étude par région. D'abord l'espace nord-américain, ensuite l'espace européen, ensuite l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et enfin vous terminez avec le continent africain. Et pour chaque espace, vous étudiez donc une organisation d'intégration, mais aussi on prend généralement un exemple de pays qu'on étudie. Les États-Unis pour l'Amérique du Nord, la France ou l'Allemagne pour l'Europe, le Japon et la Chine en Asie-Pacifique, le Sénégal pour l'Afrique, le Brésil pour l'Amérique latine. Donc dans toutes ces leçons, dans toutes ces, espaces, dans tous ces espaces, vous avez donc une leçon à étudier au programme. Et pour revenir sur la première leçon, qui est la leçon de synthèse, aujourd'hui donc, j'ai l'habitude de le dire, en géographie, les données donc sont évolutives, mais aussi sont renouvelées. Aujourd'hui, nous savons tous que le monde vient de traverser entre 2020 et 2021 une crise qui est donc la crise donc de la Covid-19. Aujourd'hui, on ne peut pas étudier la géographie de 2020 à 2019 sans pour autant faire allusion à la Covid-19. Donc, euh, essayez essayer de prendre en considération les effets de cette crise dans l'économie mondiale, parce que tous les pays sont touchés, aucun pays n'est épargné. Et dans ces pays que nous étudions, et qu'on vous demande à étudier, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous donne généralement Des données économiques. On vous donne des données économiques. Euh, le PIB, l'IDH, le commerce extérieur, les exportations, les importations, les échanges. Et tous ces secteurs, si vous regardez bien, c'est touché. Parce que la croissance du PIB a baissé au niveau mondial et pour tous les pays. Quelle est la cause C'est la Covid les exportations au niveau mondial ont baissé pour chaque pays, aussi bien les exportations que les importations. Donc c'est pourquoi je vous dis que si on vous donne, si vous, avez des données de 2020 à 2021, forcément ce sont des données qui auront euh, subi l'influence de la, de la COVID-19. Donc il faut bien prendre en compte cet élément dans l'étude en géographie. Euh, maintenant, si on l'étudie dans le cadre du système monde, qu'est-ce que cela montre Qu'est-ce que la COVID nous apprend Que les espaces sont interdépendants, que les moyens de transport ont fait que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire, qu'une maladie qui se déclare en Chine peut rapidement se propager à travers le monde. Pourquoi Grâce aux moyens de transport. Parce que la contamination donc se fait, donc c'est importé la Covid n'est pas née au Sénégal. Et pourtant, elle est là. Donc ça a été importé. D'où ça vient De la Chine. Donc c'est les personnes qui transportent. La facilité de circulation des personnes maintenant fait qu'aujourd'hui, une épidémie qui se déclare peut toucher tout le monde. Une crise qui se déclare peut toucher tout le monde. Et c'est ça, la mondialisation, c'est ça que vous étudiez. Pourquoi aujourd'hui il y a une rapide circulation des informations, une rapide circulation donc des marchandises, une rapide circulation des personnes Et quels sont les effets que cela engendre les effets, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des conséquences dommageables pour tout le monde. Ça s'est déclaré en Chine, mais ça touche toute l'humanité. Et dès que les pays, les grandes puissances sont en crise, nous aussi, nous sommes en crise. Dès qu'ils prennent des mesures, nous sommes obligés de les suivre. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est, qui est uniformisé. Donc, dans cette crise, il faut savoir, il faut saisir donc les causes, il faut saisir surtout les conséquences. Euh, et aussi les mesures qui sont prises, les mesures de confinement, les gestes barrières, tout ça, ça entre dans le cadre donc des mesures préventives de la crise. Et euh, surtout les effets au plan économique, la baisse du taux de croissance économique, les fermetures d'entreprises, l'augmentation du chômage, la faillite donc du tourisme. Là sont des effets qu'il faudra citer et saisir et pour dire que le monde aujourd'hui est en crise à cause même de la, à cause de la COVID-19. Et donc pour l'étude, pour l'étude, je ne vais pas prendre pays par pays, mais c'est comme ça qu'il faudrait les saisir. Et pour chaque pays que vous étudiez aussi, il faudrait essayer de cerner quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Surtout, restez sur ces points quand vous faites la révision. Quand la révision. Voilà, donc euh, j'ai maintenant un aspect assez pratique ici un tableau statistique où j'ai des données. Je ne sais pas si est-ce que vous voyez très bien. OK. Je, voudrais qu'on révise certains calculs. Le poids donc du PIB, du commerce extérieur, comment calculer le PIB par habitant, comment faire une représentation graphique. OK. Je vais poser donc une question. Vous avez ici les données de quatre pays, États-Unis, Chine, Japon, France. vous avez la population, le PIB global, l'IDH et le commerce extérieur. Première question, on vous dit calculer le poids du PIB et du commerce extérieur de la Chine et des États-Unis au niveau mondial. Comment il faut faire pour calculer Hein Comment on calcule ici le poids, le poids du PIB des États-Unis et de la Chine au niveau mondial Est-ce que vous savez faire ou pas Ok. Pourquoi je vous pose cette question Pourquoi je vous le pose Parce que généralement, dans les, dans les questions, dans les consignes qu'on vous donne, Beaucoup s'attendent à, à, ce qu'on leur demande, calculer le taux de couverture. Et ils se disent, ah, taux de couverture, c'est comme ça qu'on calcule. Exportation sur importation fois 100. Ou bien qu'on leur dise, calculer la balance commerciale. Ils se disent, balance commerciale, c'est exportation moins importation. Parce que j'ai la formule. Calculer le poids, ils disent, Monsieur Sal Django, le poids. Non, quand vous avez des données, il faut regarder bien les données. Par rapport à la question qui vous est posée, comment vous devez faire pour résoudre Parce qu'aujourd'hui, l'examen, c'est une résolution de problème qu'on vous donne. C'est-à-dire, on cherche à savoir la capacité de l'élève à faire face à une situation. C'est pourquoi le plus souvent, les formules telles que données en classe, généralement, on change des termes, de petits termes ou bien de petits mots, pour voir si est-ce que l'élève comprend le sens des formules qu'il donne quand on dit le poids, quand on dit le poids, c'est donc au niveau mondial. Euh, que représentent, que représente les États-Unis Que représente la Chine sur le plan du PIB Donc, pour le calculer, comment on fait Vous prenez le PIB des États-Unis, vous divisez par le total du PIB mondial, vous multipliez par 100 et vous aurez le pourcentage. Pour la Chine, vous prenez le PIB global de la Chine, vous divisez par le PIB mondial, vous multipliez par 100 et ça vous donne le, pays, le poids du PIB, ce que représente la Chine au niveau mondial. Donc, je vais écrire poids des États-Unis égale, j'aurai 21 922 milliards de dollars divisé par 84 740 milliards de dollars multiplié par 100. Ici aussi, ce n'est pas la peine de convertir, de mettre des 0, 0, 0, 0, 0. parce que le numérateur, c'est un milliard de dollars, le dénominateur, c'est 1 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas la peine de convertir, parce que les deux simplifient. Vous calculez, donc je crois que j'avais déjà fait le calcul. Si vous calculez, vous trouvez 25,86 euh, 25,86 Vous me regardez comme ça là. 25,86 <laughs> Au niveau mondial, les États-Unis représentent dans le PIB 25,86 Cela dit, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que si le PIB mondial est de 100 les États-Unis détiennent les 25,86%, c'est-à-dire le quart. Et qu'est-ce que ça démontre Qu'est-ce que ça démontre Qu'est-ce que ça montre Parce aussi, il faut savoir, calculer, mais aussi il faut il faut connaître la signification de ce que vous avez trouvé. Cela veut dire que les États-Unis représentent une grande puissance, parce que le quart du PIB mondial est détenu donc par les États-Unis. Euh, pour la Chine aussi, vous procédez par la même chose. Pour la Chine, poids de la Chine, là aussi je l'ai déjà calculé. Donc vous allez faire 16 493, 16 493 milliards de dollars divisé par 84 740 milliards de dollars multiplié par 100. OK, pour la Chine maintenant, vous trouvez combien Pour la Chine, euh, on trouve 19,4%. Voilà. 19,4%. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces deux pays En termes de comparaison, le PIB donc des États-Unis est plus élevé et c'est ce qui fait d'ailleurs que les États-Unis représentent la première puissance économique mondiale, mais aussi la Chine a une grande place dans l'économie mondiale parce que 19,4%, c'est pas rien. OK Donc c'est pour montrer tout simplement l'esprit, l'esprit dans lequel vous devez aborder euh, les questions qu'on vous posera. Parce que c'est un état d'esprit dans lequel il faut les aborder. Il ne faut pas venir avec euh, trop carré là pour se dire que c'est ça les formules je dois les appliquer tels que je l'ai. Parce que euh, l'examen aussi, c'est ça. On essaie de savoir, on essaie de... Parce que aussi, ceux qui donnent les, qui les sujets, c'est ça qu'ils cherchent à travers l'élève, la capacité de l'élève à faire face à une situation. OK euh, Représenté par un graphique pertinent, le commerce extérieur. OK. Quand on dit le commerce extérieur aussi, il faut savoir que fait allusion à exportation et importation. Ok, le commerce extérieur et l'IDH. Ici, vous avez quel type de graphique Diagramme en barre. Oui. Simple. Diagramme en barre avec, avec double entrée. C'est ce qu'on appelle un diagramme en barre avec double entrée. OK Là aussi, je crois que vous le maîtrisez. Quand on vous donne, quand vous avez des indicateurs avec des unités différentes, il faut toujours faire deux, axes. OK Donc ici, vous allez faire deux axes. Deux axes. Au niveau de cet axe, vous mettez la graduation qui est relative donc au, au commerce extérieur, milliards de dollars. Et ici, vous mettez l'IDH. Et chaque pays aura combien de barres? Chaque pays aura combien de barres? Trois. Une barre pour les exportations, une barre pour les importations et une barre pour l'IDH. Et vous laissez un espace. Une barre pour les exportations, une barre pour les importations, une barre pour l'IDH. Après, vous mettez donc des couleurs différentes pour chaque barre et vous mettez votre, votre légende. OK euh, Un autre calcul, le PIB par habitant. Le PIB par habitant. OK Donc c'est bon Le PIB par habitant. Ici maintenant, si on vous demande de calculer le PIB par habitant, pour les États-Unis par exemple, États-Unis, vous allez faire PIB par habitant égal PIB global sur population totale. OK Donc pour les États-Unis, vous aurez 318,8 milliards de dollars divisé par Non, j'ai pris la population. Je dois prendre le PIB. OK PIB par habitant égale PIB global sur population totale. OK, pour les États-Unis, vous aurez 21 922 milliards de dollars divisé par population 318,8 millions d'habitants égal. OK. Quand vous avez cette division, il faut toujours convertir le milliard, il faut multiplier par un milliard. Le million, il faut multiplier par un million. Pour avoir donc les chiffres réels. Mais si vous faites la division telle que vous l'avez ici, et que vous mettez le résultat, vous risquez de faire des erreurs. Là aussi, je crois qu'on l'a fait, on l'a refait. Il faudra faire attention à ce type de cal à ces type de calcul. Donc ici c'est milliard, il faut ajouter 9 zéros. Ici c'est millions, il faut supprimer la virgule et mettre 8-0. Ensuite, 5-0. Ensuite, voilà, très bien, vous avez compris donc. Ensuite, donc, vous faites la division et le résultat, ce sera en dollars par habitant. Donc, faites bien attention à placer les virgules. Quand vous trouvez le PIB par habitant des États-Unis, vous trouvez 5 virgules, sachez que c'est faux. Quand vous trouvez 50 virgules, sachez que c'est faux. Voilà. Parce que pays, un pays comme les États-Unis ne peut pas avoir un PIB par habitant de 5, ou bien un PIB par habitant de 0,00. Il y a des chiffres, si vous les trouvez, sachez que vous, êtes passé complètement à côté. Il faut reprendre le calcul. OK Voilà. Euh, donc, ensuite, pour de couverture, je crois que c'est déjà maîtrisé. C'est bon Taux de couverture, c'est bon. Ok, maintenant on va passer aux données, aux données démographiques. Donc là, c'est les données économiques, commerce extérieur, PIB global, c'est les données économiques. Nous allons avoir un autre tableau sur des données démographiques. Donc pour tout simplement insister sur les points peut-être qui ne sont pas, qui ne sont pas très bien comprises. Bon, c'est ça. En attendant qu'il reprend le tableau, vous avez une présentation des données économiques. L'économie, qui est une partie essentielle du programme parce que vous étudiez à travers donc, les modèles que vous étudiez en, en classe. L'économie, qui se scinde en trois secteurs. Quels sont les trois secteurs de l'économie Le secteur prix, le secteur et le secteur tertiaire. Donc si on vous donne une simple consigne où on vous demande d'analyser l'économie d'un pays, vous thématisez à travers donc ces trois secteurs. Le secteur primaire qui fait référence à l'activité agri agricole, hmm? à, à e et la, et la pêche. Donc c'est le secteur de la production, mais également les mines. non hein. Donc le secteur extractif, c'est un secteur, euh, euh, c'est une activité du secteur primaire. Le deuxième secteur, le secteur secondaire qui fait référence à, non, pas au service, euh, qui gagne, le Le secteur secondaire, c'est l'industrie, donc c'est le secteur de la trans, de la transformation. Hmm? Et enfin, le troisième secteur, c'est le secteur qui fait référence à au service, mais ici, donc surtout au commerce. Parce que euh, les, tableaux qu'on vous donne également font euh, euh, le, plus souvent référence donc, aux exportations et aux, aux importations. Donc ce qu'on appelle donc le commerce extérieur d'un pays. Et par exportation, par importation, vous pouvez calculer non seulement euh, euh, le, solde commercial, mais également le taux de le taux de exportation-importation. Donc, à chaque fois qu'on vous le donne, vous on peut vous demander de calculer le solde commercial, hmm, qui se calcule comment Exportation moyenne, importation. Donc, c'est en valeur absolue ce que également, vous pouvez les calculer, vous pouvez calculer également à partir de ces deux éléments le taux de couverture qui sera sous forme en valeur relative. Mais également, à partir du taux de couverture, vous pouvez calculer le taux de le taux de, de le taux de dépendance. Donc, par exportation, importation, production, consommation, vous pouvez faire tous ces calculs-là. Et en général, à chaque fois qu'on vous demande de faire une représentation graphique qui est liée donc à ces secteurs-là, exportation, importation, production, consommation, c'est en général sous forme de diagramme en, en barre. Donc multiple, où vous mettez donc, les deux éléments donc, de façon juste à poser et euh, euh, si vous avez comme les soldes, parce que euh, un peut être soit équilibré si donc exportation au euh, moyen importation, vous avez zéro, donc c'est nul, c'est stable, mais ça peut être inférieur à, à 1. Vous pouvez avoir une valeur négative ou une valeur positive. Si la valeur est négative, donc c'est un solde défi, déficitaire. Si c'est positif, c'est un solde excédentaire. Maintenant, la représentation des valeurs négatives, c'est possible à chaque fois que vous devez représenter une valeur négative, quand vous faites votre graphique par ce repère orthonormé-là, il faut prolonger l'axe au-dessous de, au-dessous de, de 0. Une barre peut être donc inversée à l'envers. Donc si c'est 0, vous prolongez donc l'axe au-dessous de 0 en gardant donc la même échelle. Si vous prenez donc 1 cm égale 10% là-bas, vous prenez 1 cm égale moins 10%. Donc euh, ces deux éléments qu'il vous a présentés donc les éléments donc, qui vous permettent de faire une étude éco, une étude économique à travers les, différentes, euh, les différents modèles que vous avez donc étudiés en, classe. Ensuite, pour la production et la consommation, cela fait référence à un élément essentiel, c'est l'autosuffisance alimentaire ou l'autosuffisance énergétique quand une balance commerciale donc, est déficitaire, ça veut dire que ce pays va euh, plus exporter, plus, donc je veux dire importer qu'il n'exporte. Parce que le, monde, je le dis, est comme un louement. Chaque pays amène ce qu'il a à vendre, mais également euh, achète à travers le marché mondial ce qu'il a besoin. Les pays qui parviennent à vendre plus qu'ils n'achètent, donc ont cette balance commerciale qui est excès terre. Maintenant, il y a des pays donc, qui sont en manque. Et ces pays-là qui ont besoin euh, de nourriture, que ce soit chez nous, par exemple, le riz, euh, euh, l'autosuffisance correspond à la capacité donc d'un pays à produire, donc à suffisance, non, la quantité de riz, par exemple, qu'il a besoin. Et si ce pays ne parvient pas à satisfaire cette quantité-là, ce qui lui manque, il va acheter ça à l'excès l'extérieur, ce qui va créer donc peut-être un déséquilibre commercial. Donc il va euh, passer donc au deuxième tableau. Vous suivez et vous prenez note et des questions. Voilà, donc euh, je disais que tout à l'heure, vous aviez des données économiques. Là, maintenant, ce sont des données démographiques. Vous savez, en géographie, vous avez ces ces trois possibilités, ou bien ces trois secteurs, ou bien ces trois domaines. La géographie économique, comme les données que j'avais données tout à l'heure, la géographie humaine, comme ici, ou bien la géographie physique. Euh, pour le nouveau programme, les leçons qui sont relatives à la géographie physique sont un peu élaguées, à part les atouts et les handicaps de la nature dans l'espace nord-américain. Il y a aussi au niveau de l'Asie-Pacifique, vous l'avez étudié, c'est-à-dire les facteurs d'émergence de l'Asie-Pacifique. Parmi les facteurs d'émergence de l'Asie-Pacifique, il y a des contraintes naturelles, notamment les, euh, les, les, les, montagnes, la présence de montagnes, la présence de séismes, la présence d'explosions volcaniques, la présence aussi de vents très violents qui sont des cyclones. Donc tout ce qui relève de la nature et du domaine de la géographie physique, climat, végétation, relief, hydrographie. C'est du domaine de la géographie physique. Et si vous regardez bien le programme, pratiquement les leçons qui portent sur ces aspects-là ne sont pas très nombreuses. Par contre, le plus souvent, ce qu'on traite, c'est du domaine de la géographie économique ou bien de la géographie humaine. Les exemples que je vais donner tout à l'heure, tout ce qui est relatif au solde commercial, aux taux de couverture, au PIB, au taux de croissance du PIB. Ça, c'est des données relatives à l'économie. Mais ici, quand on parle de population, quand on parle de pourcentage de jeunes, quand on parle de pourcentage de vieux, quand on parle de vieillissement de la population, c'est des données éco, c'est des données démographiques. Là aussi, pourquoi je donne ces, ces, ces, ces chiffres C'est pour vous dire toujours que dans l'esprit, l'esprit dans lequel vous devez vous mettre, pour vous dire que à l'examen, on ne vous donnera jamais des choses que vous n'avez jamais vues. Peut-être on peut vous le donner sous d'autres formes. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai changé un peu. Par exemple, ici, au lieu de mettre, euh, j'ai mis naissance et décès. Mais qu'est-ce que ça représente Taux de natalité et taux de mortalité. Voilà. J'ai mis taux de jeunes et taux de vieux. Qu'est-ce que ça représente en réalité que ça représente en réalité. Ce sont les classes d'âge, c'est-à-dire la population âgée de 0 à 14 ans. Vous avez l'habitude de le voir comme ça. Ensuite, les vieux, c'est la population âgée de 64 ans et plus. Ensuite, entre les deux, il y a une tranche d'âge constituée par les adultes, les adultes, 15 à 64 ans. Ce sont les adultes. OK Première question. estimez la population puis le PIB du Brésil en 2025. Euh, sur les consignes aussi, je suis en train de faire la méthodologie. Hein. <laughs> sur les consignes aussi, il faudra bien lire la consigne. Et toute la consigne, intégralement. Parce qu'il y en a qui, qui lisent le début et hop, ils sautent sur la question alors que généralement ce qui est plus important se trouve à la fin. Donc il faut lire intégralement la consigne, prendre le temps de lire, de savoir ce qu'on vous demande exactement pour pouvoir répondre à la question, aussi bien en histoire qu'en géographie. Parce que c'est des tâches précises qu'on vous demande. Donc, estimer le PIB, la population du Brésil, la population, puis le PIB du Brésil. OK, comment vous allez procéder ici Qu'est-ce qu'il faut calculer d'abord le taux d'accroissement naturel. Donc, on va calculer le taux d'accroissement naturel. Taux d'accroissement naturel égal, égal taux de natalité moins taux de mortalité sur 10. Bon, vous savez, ces calculs, ces calculs élémentaires, toujours Sei lá. S'il vous plaît là. Ok, je disais, euh, quand vous faites les séances de révision, il euh, y a de ces calculs qu'il faut maîtriser, qu'il ne faut pas rater, parce que c'est facile, c'est simple. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'à l'examen, quand on le donne, il y a des élèves qui passent à côté. Par exemple, un élève ne doit pas faire des erreurs en calculant le taux d'accroissement naturel. C'est inadmissible. Un élève ne doit pas faire d'erreur en faisant une confusion. Au lieu de faire solde commercial exportation moins importation, il fait importation moins exportation. Là aussi, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Taux de couverture, exportation sur importation fois 100. Vous mettez les unités en pourcentage. Donc, il y a ces, de ces formules que vous avez étudié depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Là, il ne faut pas faire d'erreur là-dessus. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi, on ne veut pas vous donner des choses extraordinaires. Ok, je suis sûr que si je donnais ce calcul-là ici, tout le monde ne va, je ne vais pas avoir 100%. Non, c'est sûr. Il y en a qui ne vont pas trouver. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment déplorable. Donc, il y a de ces calculs très simples. Il faut savoir les... Il ne faut pas les rater. OK donc, vous allez avoir naissance 13,92, 13,92 pour 1000, moins décès 6,24 pour 1000 sur 10. Ok, donnez-moi le résultat. 13,92 moins 6,24, 0,0. 0 Donnez-moi le résultat ici d'abord. 13,92 moins 6,24, c'est combien Le résultat ici seulement. Hein 0 Non, non, non. Il ne pas 0 7. Voilà. 7 pour 1000 sur 10 0,768 D'accord Il d'accord faut faire attention hein. ok maintenant l'estimation posée à la forme Pn égale P0 facteur de 1 plus taux le taux vous l'avez déjà 0,768 sur 100 à la puissance N. Donc on a demandé 2000, 2025, je dois faire 2025 moins 2020. Ce qui fait que N égale 5. Voilà. Donc P0, c'est la population de départ. C'est 211,04 millions d'habitants. OK Facteur 2, 1. Je ne vais pas terminer le calcul. Hein. Plus 0,768 sur 100 à la puissance 5. Voilà, maintenant, après avoir posé cette opération, première chose, vous faites ici la division. 0,764, 768 divisé par 100. Vous avez un résultat. Vous prenez 1 plus ce résultat. Vous portez le résultat à la puissance. Ensuite, vous multipliez par 211,04. Et le résultat, ce sera un million d'habitants. OK Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'en 2020, la population du Brésil est de 211,04. Et si cette population augmente de 0,768% par année, cette population sera de... C'est ça que vous avez trouvé. Donc c'est ça qu'on appelle l'estimation. Pourquoi j'insiste sur ça Parce que c'est généralement des calculs qui reviennent à l'examen. L'estimation, le PIB par habitant, le taux de croissance, euh, le taux de couverture, généralement, c'est des calculs qui viennent à l'examen. Donc, il faut les maîtriser, très maîtriser, avant de chercher les autres plus compliqués. Maîtriser les plus simples là, <laughs> avant de chercher maintenant à savoir les plus compliqués. OK. Maintenant, Deuxième question, le PIB du Brésil. Quand on estime la population, le taux de croissance sera donc le taux d'accroissement naturel. C'est ça qui va représenter notre taux. Mais quand on estime le PIB, c'est le taux de croissance du PIB qui va représenter notre taux. D'accord Donc c'est deux qui sont différents l'estimation de la population et l'estimation du PIB. Quand on fait l'estimation du PIB, il faut prendre le, taux de croissance du PIB comme votre taux. Par exemple, ici, on aura, pour l'estimation du, PIB, je vais mettre estimation du PIB, estimation du PIB, PN égale, je vais prendre le PIB, voilà, 20,53 25,3,2 milliards de dollars. Faites attention une fois aux unités. Milliards de dollars. Facteur 2, c'est la même formule. 1 plus 1,11 sur 100 à la puissance n, c'est-à-dire à la puissance 5. Et je fais le calcul. Après avoir fini, je mets milliards de dollars sur le résultat final n'est pas la peine ici aussi de mettre des 0, 0, 0. La conversion, vous le faites que, que, par exemple, au numérateur, ou au dénominateur, vous avez deux chiffres qui n'ont pas la même unité. Dans ce cas, il faut faire la conversion. Mais si les chiffres ont la même unité, ce n'est pas la peine de faire une conversion. OK, calculer en valeur absolue les différentes classes d'âge. OK, quelqu'un maintenant pour faire cette opération en valeur absolue Je peux effacer, c'est bon. Hein? Je peux effacer. La valeur absolue des différentes classes d'âge. Comment on calcule Ok. Le pourcentage vous avez un pourcentage des jeunes, 21,7%. et vous avez la population totale. Pour connaître la valeur absolue, qu'est-ce que vous allez faire Comment on calcule la valeur absolue Il faut prendre le pourcentage multiplié par le total divisé par 100. Voilà. Donc ici, on va prendre valeur absolue égale proportion multipliée par total sur 100. Donc ici, on aura pour les jeunes, pour les jeunes, 21,7 multiplié par 211,04 millions, millions d'habitants sur 100. C'est ça qui vous donne la valeur absolue. La valeur relative, il faut prendre la proportion divisée par le total multiplié par 100. Là aussi, je crois que vous l'avez déjà maîtrisé, comme on avait déjà, comme on avait fait tout à l'heure avec le poids du PIB et du commerce extérieur. Il faut prendre tota-, la proportion divisée par total fois 100, si on calcule la valeur relative. Mais pour la valeur absolue, il faut prendre la proportion multipliée par le total divisé par 100. Ici aussi, ce n'est pas la peine de convertir. Faites votre calcul, 21,7 multiplié par 211,04, le tout divisé par 100. Après, vous mettez donc millions, on peut dire millions de jeunes. C'est des jeunes. Millions de jeunes. Vous le faites aussi pour les adultes. Et vous aurez donc la proportion des adultes la, proportion du moins des, des vieux. Donc vous avez la proportion des jeunes, la proportion des vieux, la proportion des adultes, vous pouvez le savoir. Comment le savoir Vous faites 100% moins 21,7% plus 8,5% cela vous donne la proportion des adultes. Parce que les trois doivent faire 100. Donc si vous connaissez les deux, vous pouvez en déduire le troisième. D'accord Donc là aussi, c'est des, petites astuces. Par exemple, quand on vous dit calculer les, ou bien représenter les différentes classes d'âge et qu'on vous a donné seulement deux, il ne faut pas représenter seulement les deux. Il faut chercher donc la troisième classe d'âge. Comment le chercher Vous faites 100% moins la somme des deux classes d'âge parce que le total fait 100%. OK Voilà, donc euh, c'était ça la, la, deuxième question. Donc tout ceci maintenant pour dire quoi Pour dire que faites bien attention aux questions et dites-vous que ce qu'on vous demande, vous êtes capable de le faire. On ne vous donnera pas, c'est moi qui vous le dis ici, on ne vous donnera pas des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc dites-vous que vous êtes dans les dispositions de le faire. Mais ce qui reste, c'est l'attention de savoir exactement ce qu'on vous demande et d'y répondre. Voilà. Voilà donc euh, pour la géographie. Hein? Bonne journée. <laughs> Ok. Donc, euh, en attendant qu'il souffre, pour vous présenter, je pense que c'est la partie la plus importante, la méthodologie du commentaire historique et de la dessert, et de la dissertation. Et dans cette partie, euh, je dis que il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une, concentration. Devant un sujet, il faut savoir, comme il a dit, qu'est-ce qu'on me demande de faire et qu'est-ce que je suis en train également de, de faire euh, Si on prend la dissertation, tout le monde, vous tous, vous savez, vous comprenez que la dissertation comprend trois parties. L'intro, diction, le développement et la conclusion. Vous tous également, vous savez très bien que l'introduction euh, comprend à son tour trois sous par Partie, Amenez le sujet. Posez la problématique et annoncer votre plan. Mais parfois, vous, votre problème, c'est la pratique. Comment je peux comprendre une chose en théorie, mais comment je peux pratiquer ça pour ne pas donc, passer à, à côté. Et pour ça, il faut à chaque fois avoir conscience de l'action que tu es en train de, de poser à chaque fois que vous êtes devant votre sujet et que vous avez choisi la dissertation, d'ailleurs même, il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent dans un sujet euh, de façon automatique de prendre le commentaire sans même regarder la, la dissertation. Donc si, si, vous êtes euh, si vous allez donc à la guerre, il faut amener donc toutes les armes possibles. Donc parfois le sujet de dissertation peut être beaucoup plus facile que le sujet de, de commentaire mais parfois les élèves ferment les yeux pour choisir que le père alors que la dissertation pouvait être beaucoup plus facile pour, eux. Mais dans le cas du choix de la dissertation, il faut comprendre que ces trois parties-là qui composent la dissertation, introduction, développement et conclusion, et que tu fais la euh, l'introduction, tu fais également trois parties. Et dans chaque partie, tu dois être en conscience euh, sur le fait de savoir qu'est-ce que je suis en train de, de faire. L'introduction d'une dissertation, après il va l'aborder, n'est pas l'introduction d'un cours. Dans la première partie, quand tu amènes le sujet, donc il faut poser donc, le contexte en répondant à trois questions. Hmm? Quelles sont les trois questions donc, auxquelles on répond quand on amène le sujet hmm? on, répond à trois questions dans la première partie de l'introduction, c'est-à-dire amener le, le, sujet. Vous répondez à la question, hein, Attends. à la question pour, pourquoi, hein, pourquoi, donc dans ce pourquoi-là, vous définissez le, vous définissez le thème. Ensuite, à la question, hmm? quand, quand, donc vous ne pouvez pas présenter, euh, faire euh, amener un sujet sans poser ce qu'on appelle le cadre temporel. Et le cadre temporel, donc, est allé au cadre spa, spatial, donc, auquel tu vas répondre à la question. Hmm, quelle est la question que nous le lieu Où Quoi hein? Quand Et où ces trois réponses-là doivent apparaître obligatoirement dans la première partie de votre intro, introduction. Et ensuite, passe à la deuxième étape, c'est quoi Poser la, la, la problématique. Et la problématique se pose euh, en répondant à la question, à la question, à la question pour pourquoi. Et vous posez donc euh, euh, l'explication du, du sujet. Et dans la troisième partie, bien sûr, vous annoncez le plan. Le plan, c'est comment je vais aborder ma, ma dissertation. Et le développement n'est que la reproduction hmm, du plan que tu as annoncé, que tu, vas développer. Ensuite, vous passez par la, conclu, la conclusion où vous posez le, bilan et les, perspectives. les D'accord, avant, avant, avant. Et, les perspectives bah, Ils vont partir avec ça après ça. Donc, en attendant que M. Sall termine euh, sa euh, présentation, euh, on va peut-être vous passer la parole, M. Sissé, pour vous adresser un peu à l'élève, parce que c'est la, dernière partie. Hmm? le directeur, prenez la parole. C'est la dernière partie. Donc après, on va terminer. Peut-être vous allez jeter quelques, quelques lancers, quelques mots à l'essence, à Amadou. Après, il va terminer par la méthodologie. Donc on salue la présence de M. Ibrahim Kamara. Euh, bonsoir. Bon, je sais que salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen di bég lool ci teewaay bu mag bii ngeen teew te teewaay bi dara waralu ko lu dul rekk xam ne ak lu mën a xew xam ne ak lu mën a xew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 bobu ëllëgé nga man ko jariñoo jariñ sa bop yaakaar naa ni moom bokk na ci li leen taxa dajé fi tay ngir yalla jëm ñi tok di seen professeur waye jambar ji mag gi nga xamni tuwar tubaarkàl la seen ndigaay la seen xarit la seen mbokk la seen am di la muy Ousmane Cissé initié ñi su ko defee yaakaar loolu amna solo ndax tay ji lii Ousmane def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 ñu fal ma ci gouvernement bi ma dellusi wat du fay ko weer du ko def ci sama poche sama rek wara jang wara am diplôme wara am taxaway bu ëllëgé fi ma tok ñom ñu ñëw tok fi te duma jël sama alal def ko ci ñom su ëllëgé bu ñu réussir keneen may réussir seen waaju réussir ngeen réussir mo tax ngeen toog nii tey damay yëkkati cadre rek ubbil ko ndax da ngeen di njabot te borom xel ngeen boroomi xalaat ngeen borom gis-gis ngeen bu ngeen di jàng dañ leen a jàngaloo pour ngeen am xel am xam-xam waaye nag bi ci am solo te gën ci am taxawaay mooy fexe ba am fulla am fayda ci seen bopp bu ngeen jàngee ba pare xam li ngeen bëgg xam fi ngeen jëm bu leen kenn nax dama yaakaar ni nag su nit di sonn waajuram di sonn muy sonn ci boppam di jënd craie di jënd bic di dem école di dem di delsi da bëgg bu ëllëgé fi Ousmane Cissé tok fi professeur yi tok fi Sénégal tollu fi gouvernement tollu fi président tollu fi ministre toll doomu kebe maire bu ngeen xolé gis leen ci bir ñi ñii war na wara mëna nek ba nekk dañ leen doon nuyu rek di ubbi suñu directeur mu and ak xaritam yu baax yi tok professeur bu mag bi Momar Mbay nek fi ci ndand Fall ci ni bu ndand fofu lay jangale su ñewé ànd ak ñun ñu fekk wa waa Kébémer fekk ci fi suñu rek suñu jarbat ma bok ci ay communicateur am jaadu na balaa jël kàddu mu nuyo yeen wax leen ki ngeen am ku mu doon lu mu mel ci yeen lu mu bëgg ci yeen fu ngeen bëgg ngeen yegg fa motax bisu tay bi su doon ñaari fan bu doon ñetti fan

Voilà, euh, merci Imam. Je pense que tout d'abord, euh, je vais présenter, s'il vous plaît, je vais présenter mes excuses parce que j'aurais pu être là dès le début. J'avais promis au professeur Sall d'être là dès le début du cours. Donc je regrette un peu d'avoir été un peu en retard mais parce qu'il y a des cérémonies de condoléances où j'étais parti à KMR. Euh, je suis très satisfait, très, très, très satisfait de ce que j'ai vu. Professeur Sall, j'ai été très séduit, énormément. Et j'ai suivi, je me suis déplacé pour m'asseoir là-bas, pour suivre la présentation. Parce que j'ai une formation de géologue. Je suis intéressé à l'histoire et à la géographie. Je me rappelle même à l'épreuve du bac, j'avais 15 sur 20 en histoire Donc, euh, c'est pourquoi je me suis déplacé pour non pas suivre le cours, mais me rappeler du cours que j'avais pris. Et c'est exactement exactement, avec toute la pertinence, le contenu, le sérieux, la rigueur, la jeunesse et l'envie de transférer et de transmettre des connaissances. Je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter. Je dois aussi témoigner que le professeur Sall ce qu'il vient de faire, il le fait gratuitement. Il m'a dit, il m'a dit que je n'ai besoin d'aucun franc et je ne perçois aucun franc et ça je le fais parce que ce sont mes élèves. Et c'est important. Je remercie également le professeur Guy parce que je vois avec euh, euh, sa forme de communication une maîtrise, une sagesse, une capacité de synthèse et surtout à vous amener à l'essentiel, à comprendre ce qui est essentiel dans ce qui a été dit et présenté par le professeur Khal. Je vous remercie infiniment. Euh, je ne cesserai de, encore de remercier mon frère, le professeur K. Cette idée, cette idée est l'idée du professeur K. C'est lui-même. C'est lui-même, c'est lui-même qui me l'a proposé. Et ce matin, je vous ai expliqué Songe a dit oui, je vais venir le faire gratuitement. Et notre frère Maud Sal également le fait aujourd'hui gratuitement. Et ça, si on le fait, si on le fait, parce que de leen parce que man man awma ko woon kon amna yaakar bu reey ci yéen seeni waajur amna yaakar bu reey ci yéen nun den fexé lepp lo xamni meun nan ko den len jappalé ba li ngeen xamni ne ci duggu yalla sottal ko ak jàmm ak salam donc je remercie mon frère cham Mor pour les propos et la clairvoyance la profondeur il a amené le la discussion a un niveau de développement assez intéressant on va continuer le chemin Ibrahim Kamara qui est là c'est le premier à m'appeler et à se féliciter du choix fait pour que le professeur Sall fasse cette présentation tout à l'heure quand je me suis retourné Monsieur me suis ici Kamara je vous remercie Maintenant, je pense qu'avant de retourner la parole au professeur Sall, je voudrais tout simplement vous demander de balma ak ndax xamna ni sonn ngeen hmm? léegi Amadou li wax Amadou li wax Amadou loolu la def bu ne incha allah yéen doo leen ci bokk ndax dama ñaan yàlla ngeen am mbag mais dama wax Amadou booy seconde yi ak booy première yi ci ginnaaw nu def tournoi